trilling me? oh, man, silly.

Merci. Repose en paix, papa. Allez, Didier, on peut, on peut passer par... Bronco. au stade euh, Aline Sutoé Gata de Ziguinchor. Au de Ziguinchor, nous allons vivre ensemble avec vous euh, cette finale de la Coupe du Maire, la finale de la Coupe du Maire de Ziguinchor avec la première affiche chez les dames. Coach, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diallo. Coach, vous avez, euh, vous étendez vos tentacules tout le temps. ce n'est pas seulement le, le volleyball, il y a également le basketball qui vous intéresse. Mais c'est vrai, aujourd'hui c'est la grande fête quand même du basketball à l'échelle régionale. J'espère que la fête sera très belle. CMT face à Larry Mohamed Sanya, bonsoir. Bonsoir Suleiman Diallo, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs du groupe euh, Média du Sud. Une belle affiche pour cette première, euh, cette première rencontre. Mohamed, euh, vous avez suivi cette équipe, ces équipes, je vais dire, du CMT et de Larry Diouf depuis le début de ce, de ce tournoi. Aujourd'hui, euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire De braves euh, dames qui euh, savent euh, donc manipuler la balle orange. Ça, il faut le dire parce que depuis le début de cette compétition, nous avons partagé des moments forts avec ces, basketteuses et basketteuses qui ont donc montré leur talent lors de ce tournoi. Aujourd'hui, c'est le c'est la dernière journée et je pense que seuls les, les meilleurs d'arriver à cette euh, euh, finale qui va se disputer d'un moment à l'autre. Et je pense que la finale sera belle parce que c'est euh, des filles qui ont du talent et qui ont montré vraiment leur performance durant cette compétition sur le mondial. Absolument, absolument Mohamed. Ces deux équipes ont montré vraiment leur savoir-faire concernant ce, sport. coach, aujourd'hui, quelle peut être la clé de, de ce match entre ces deux équipes Bon, il faut dire que donc, ce n'est pas le même niveau. CMT a eu la chance d'évoluer pendant deux ans en première division. En principe, l'équipe de CMT part largement favori. Mais il ne faut pas sous-estimer l'équipe de basketball, L'équipe de la aussi aspire à jouer sous peu les grands rôles dans ce championnat national. Ok Donc, on peut dire que c'est 70 sur 30. Euh, on voit sur les images le coach de CMT qui euh, parle avec ses, joueuses. On sait que la rencontre ne sera pas du tout euh, facile. nous, ce qu'on va faire, on va aller du côté de la régie pour une page publicitaire et on revient juste après pour vivre ces moments de, sport, ces moments également de basketball qui une fois le basketball euh, local. On va aller en régie, suivre une page publicitaire et puis on revient juste après. fiable et euh, fidèle. C'est important d'occuper euh, toutes les régions, mais aussi euh, bah, pour, que, la Casamance est quand même assez en retrait par rapport à la capitale. Et donc c'est important que les Casamancais n'ont pas besoin d'aller forcément à Dakar pour trouver les produits seigneurie. Ce sont les produits qui sont venus à eux. Ce rapprochement avec la Casamance fait des heureux. Les peintres de la zone sud peuvent désormais compter sur un produit de qualité. Comment c'est mon peinture, c'est produit PPC, PPG commencé à ma peinture produits produit Dans ma dama il ak a produit yu qui balaa xam seigneurie. mais bi ma xamee seigneur car machallah, je ne porte chapeau quoi jox si maintenant naa lañ baxane ni ki ay kangam la ñu chez li ñu parce que produit yi ñu am c'est des produits de haute gamme et produits de qualité Yo xamante ne yow mii sa peinture bi boo koy jëfandikoo sax da ngay dal quoi doo am dara le tiit parce que nga xam ni boo fa jógee buñ la yëkkatul kenn du la wàccee franchement parler ay produits Il s'agira également d'accompagner ces peintres afin qu'ils fassent bon usage du produit et que l'utilisateur final soit satisfait du travail. Aujourd'hui, euh, vendre, les produits, j'ai envie de dire que c'est facile, mais euh, ce qui est plus important, c'est le service après-vente derrière, c'est l'accompagnement des clients, c'est la formation des peintres, c'est euh, trouver des solutions aux problèmes. Je vois ici, il pleut beaucoup, on voit beaucoup de problèmes sur les façades, et on a les produits qu'il faut pour ça. Donc euh, c'est d'accompagner les peintres et, et, puis les clients pour avoir les solutions. En plus de cette représentation à Ziguinchor, une entité est ouverte au Cap Secret dans le souci d'être aux côtés des applicateurs et des architectes. Nous nous représentons ici Seigneurie, moi PPG. je suis ngi Cap Skirring fii sama frère Mamadou Oulé Diallo là. nekk fii moom mooy jaay peinture ça veut dire léegi peinture bi nit soxalatul dem Dakar nit fii la war a nekke mu ñëw jënd fii peinture bi léegi balaa nga dem dakaar nga jënd foofu peinture bi soo ñëwee fii lépp lu am seigneurie dakaar mu ngi fii eh, eh, Ziguinchor et Cap Skirring waa lépp loo bugga si peinture en couleur en naturel yëpp am na fi loolu la ñuy kii njëriñ bi nit ñi nañ ñu njëriñoo peinture bi ñu teste ko ñu xam lan mooy peinture seigneurie PPG Sénégal est aussi conscient des enjeux de l'heure et apporte une solution à la question environnementale. Bah, je pense que l'environnement, c'est très important et aussi le, bien-être de chaque, euh, chaque personne qui utilise la peinture, que ce soit l'applicateur ou que ce soit celui qui, vit, le consommateur. Donc aujourd'hui, euh, on investit énormément d'argent dans la recherche et notre priorité, c'est ça. Et aujourd'hui, on a, des normes de plomb qui sont bien inférieures euh, par rapport à certains concurrents. Et l'idée aujourd'hui, c'est que le Sénégal euh, apporte beaucoup d'importance à ce sujet-là. Et euh, on est prêt, on est prêt à y répondre. Et euh, pour moi, c'est un des sujets les plus importants de la peinture. C'est réduire, c'est d'exiger une norme de plomb marque numéro 1 en Afrique francophone, Seigneurie est implantée dans 13 pays du continent africain. En plus des 500 revendeurs en Afrique, la Casamance peut désormais s'approvisionner chez Diallo et Fils à Boucotte et au Cap Secret. Seigneurie, la performance de vos projets. c'est parti. Coach, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce début de match Mais c'est actuellement le score n'a pas évolué, donc c'est à 0-0. Donc c'est un match extrêmement serré où les gens, les équipes sont en train de se rechercher. Au moins, il scorer le premier. Le premier point est extrêmement important. C'est pourquoi les gens dans la précipitation. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une folle ambiance ici au stadium à Sitoé Diata. C'est vraiment la fête du basketball. C'est important ces rendez-vous, coach. Mais, extrêmement important. J'espère qu'à part la ville, euh, la de Dakar, il n'y a aucune ville qui organise une, fête aussi à l'endroit des, des, Ça, c'est important. C'est pourquoi on remercie le maire de la commune et ensuite à la Ligue régionale de basketball pour faire la promotion du basket à l'échelle régionale. Mohamed, vous attendez toujours le premier point, les deux premiers points. On nous fait attendre encore. Jusqu'à présent, euh, les filles euh, qui sont euh, maladroites devant le panier, jusque-là, nous avons certainement joué une minute et pas encore de deux points. Certainement, ce sera les premier. Et voilà. Deux points. Deux points de l'arrivée. Donc, euh, les autres sont déjà ouvertes. SMT aussi qui est faute. voilà, la faute. qu'est-ce qui va se passer, coach Donc, euh, au moment où la fille s'apprêtait à tirer, donc on a eu à taper sur, la, sur sa main. Donc, ça fait, on accorde deux lancers francs va bénéficier de deux lancers Absolument. En tout cas, on, voit une bonne présence euh, défensive, mais également au niveau de l'attaque. Les, Alors, ça fait un point. L'arrive 2, CMP 1. Le deuxième. Il est bon. de partout. Deux partout. Égalisation euh, parfaite. Les filles de Larry donc, qui euh, vont à l'attaque, cette fois-ci avec euh, la numéro 9. Euh, Vous voyez, les filles de Larry sont extrêmement intelligentes. Elles jouent maintenant avec deux meneuses. Ce qui fait qu'avec deux meneuses, donc la souris de balle en principe ne doit pas poser le plan. c'est pourquoi CMT a eu toutes les peines du monde à continuer de, Pourquoi ce choix Pourquoi deux meneuses Pourquoi Parce que il arrive des mois où on fait un marquage strict sur la première meneuse. Donc pour sortir la balle de la zone arrière pour de la zone avant pour problème. Or, mais quand vous mettez deux meneuses, donc en matière de saut de balle, vous n'avez pas de problème cas, merci. Merci à tous euh, pour euh, l'attention que vous nous portez. Vous êtes en direct sur les plateformes digitales du groupe Média C'est là elle joue comme meneuse. la, première ah, meneuse. la, deuxième meneuse. Voilà, vous voyez qu'elle tourne avec deux meneuses. Mais au point de vue attaque, ça pose problème parce qu'elles sont handicapées par la taille. Attention, trois points. Trois points manqués. Raté. Raté. pour CMT. Donc, une défense extrêmement agressive de la part des filles Qu'est-ce qu'elle fait Elle pénètre. Et c'est un panier. fait 4, CMT, 4. L'arrive 2. L'arrivée 2, CMT 4. Qui, qui, qui, qui prend l'avantage. Oui. Nous venons nos au final. Euh, SMT Waly Diouf. Il a poussé. voilà waa ji buuma na pour moi. mais Mohamed Mohamed man xaw ma ndax setlu nga coach. coach bu SMT dugalee. waaw ci lay gën a le SMT la non non non je suis là pour le basket de Ziguinchor. Hein. moi j'ai pas d'équipe j'ai pas d'équipe. coach Yahya Ndiaye qui fait euh, du bien au sport local. oui oui oui oui elle démarre une attaque c'est la meneuse qu'est-ce qu'elle fait voilà qu'est-ce qu'elle fait rebond. Ça chauffe sur la raquette. Contre-attaque, c'est une malienne. Qu'est-ce qu'elle fait Elle rate. Elle rate. C'est des occasions qu'il faut C'est des, occasions qu'il faut saisir. C'est des paniers, des points à prendre quand même. Elle a Semté, Fils, la réduit. Voilà, on commence à creuser l'écart gauche. Nous voyons que l'équipe de CMT est bien entrée dans, le match. Mais l'équipe de CMT a beaucoup de métiers c'est nous mieux complexe. En direct euh, sur les plateformes du groupe Média du Sud, GMS, euh, sur euh, Facebook, mais également sur YouTube. Merci de votre attention. Je suis avec Mohamed Sagna.

la défense de SMT nous présente. balle par par donc des tax défensivement gis nañu wa CMT taxaw nañu ko. CMT taxaw parce que SMT ah, dañu am métier parce que bi moy deux ans actuellement j'ai première or que la sont dans ce circuit là donc en principe CMT un peu le dessus sur les premières mais Larry n'a pas dit son dernier mot. waaw ñu gis ni aujourd'hui bi Tamor à Marie Diouf noonu laaj bi pour essayer donc de euh, réajuster les choses ngir ñu mën euh, ñëwaat parce que semte nu ñu dooree ni daa melni bëgg nañu creuser écart bi. waaw moo tax bu commencé entraîneur bi nga que les filles commencent à baisser en régime pour aller sport bi la Diouf amna na deux CMT am 4 euh, am 6 ce qui fait que les les attaques ne sont pas posées parce que souvent elles vendent

donc le score est de 6 pour CMT 2 pour LARIDJOUF. voilà CMT Vous me ballon blanc ballon ballon blanc. ballon pour les blancs. voilà CMT nous ngi du di avec avec dossard numéro 10 pour le partenaire ñu ngi euh, euh, remonter la balle c'est fait attention voilà air ball. sortie de balle sortie de balle. sortie de balle ballon LARIDJOUF. La Diouf pour attaquer certainement pour essayer de réduire euh, l'écart parce que là je vois que cette équipe de CMT est bien assise. Voilà, elle remonte la défense pour jouer une défense très agressive à partir de la zone avant. Vous avez vu, donc il y a un pressing tout terrain qui s'effectue au niveau de la première. Vous voyez, elles ont mis un pressing très haut. Il y a une faute. Alors qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il dit J'ai l'impression qu'il y a Donc il y a marché marché. Donc euh, la fille a marché, a marché. Donc, euh, ballon, la Larigou. Mais il faut remettre de l'autre côté la troupe à l'écart, qui a wow. un spectacle. En tout cas, euh, l'idée stadium à l'Institut de Diata, tey ci guddi gi Mohamed Sagna. na te dagan na comme ça Ndiogo ni mu ko waxee. dagan ñu gis ni euh, ñi aaye boor bële ak seen sabar olof. wallaahi boor bële waa Ale Casa. maa la wax lii ñu gis ni euh, euh, <laughs> waa Ziguinchor génn si nañu. ndeysaan pour ñëw supporter équipe yi nga xamante ne ñoo nekk di jongante ci waxtu bi wa CMT ñoo ngi doxal ak bal bi. dosa numéro 10 gis naa ni kooku nag nekk nag ki nga xamante ne ku sawar ko. ah xale bi daal xale bi am na lu mu àndal. waaw mais elle fait partie des

moins même au minimum de 12 points par match donc laprès après-midi donc boo ko en principe au niveau de la à la dimension inférieure c'est-à-dire avec les équipes de 2-2 tu peux scorer plus que ça. absolument absolument. c'est le parce que la finale une finale se se gagne elle ne se joue pas une finale se gagne te vous déjà wala mais c'est important c'est important mais au basket tout peut arriver alors qu'est-ce qu'il y a Il y a eu un panier. Il y a marché. marché. Donc au moment où elle recevait la balle, elle n'était pas sur ses appuis. Waouh, elle n'était pas sur ses appuis et du coup nous apercevons Donc, le marché, ballon pour CMT. CMT qui euh, le panier annulé. le panier annulé. Voilà, CMT qui donc, reprend. CMT 8 8, Rive 2. Tout à fait. Donc euh, le score euh, qui évolue en faveur de CMT Basket Club avec ces braves demoiselles qui sont en train donc de creuser l'écart. Au moment où nous vous parlons, c'est la Diouf qui mène, qui, donc, est en train donc de jouer la balle. C'est CMT qui Ballon perdu parce que CMT est en train de faire un boxing tout terrain. Mhm. Ce qui fait que les filles pas le temps de réfléchir. À chaque fois qu'elle contrôle la balle, il y a une personne qui est là en train de mettre la pression. C'est bien qu'il y a beaucoup de personnes qui côté de la rivière. Donc elles sont novices, donc ils ont des que les gens posent. Et ça pose beaucoup de problèmes aux débutants. Vous voyez que les Trois points manqués, Trois points manqués, elle a failli marquer les trois points. Oui, dafay La bëgg na deux points la fay am ah, deux points la fay am à 10 va tenter 3 points bi mu càng mu dugalaat bal bi ci paquet ba ñu xeex def deux points boo amul 2 donc elle marque les 2 points elle bénéficie encore d'un lancer franc parce qu'au moment où il les exécute. on a eu à toucher sa main donc on lui a encore accordé une autre faveur cest qui fait qu'elle bénéficie encore d'un lancer franc donc si elle marque ça sera 11 11 11 donc 10. on est à 10 2 un petit inquiétude de la part de coach de la région. voilà 11 2 10 2 pour le moment xam naa ni ballon CMT ballon pour Lari Diouf. Lari Diouf waay. qu'est-ce que l'arbitre dit. am na lu xew. arbitre yaa ngi waxtaan seen biir. waa Fomba Mohamed Mohamed waa ji euh, y a une violation. au moment où vous devez tirer. il y a la fille de de Larry qui est entrée avant le tir. si bien qu'on remet encore la balle au numéro 10 elle va encore bénéficier d'un lancer franc. coach Yahya Ndiaye notre consultant. c'est parti voilà il est bon. elle a un point Larry ça fait 11 2 CMT 2 11 11 11 2 voilà. Tire. Mohamed euh, coach Yaxya Ndiaye daf lay commenter match bi. ba pare mu jox la xam-xam ci basketball. mu nekk lu am solo. voilà c'est une malienne donc voilà. il faut dire que CMT est venu avec une grande armada parce qu'il y a deux Maliens qui sont actuellement au niveau de l'équipe. C'est la, seule équipe, c'est la seule équipe apparemment au niveau local qui a ce melting pot là, euh, qui, recrute dans la sous-région. C'est vrai, c'est vrai. Mais de l'autre côté, euh, au niveau de la région, parce qu'on a repoussé l'équipe de basket, le CMT. Il y a marché. Mais accordé plus la faute. Il y a accordé plus la faute. Parfait. On a marqué les paniers, on a eu à toucher sa main. Donc elle va bénéficier encore de la saison. Donc elle marque les deux conhece essa música, please. fondamental outillé de dignité. Qu'est-ce qu'elle va marquer par ma vie Très athlétique, une fille qui vraiment qui peut jouer les grands rôles tout peu. Voilà, bien Donc, joué. 3. Ça fait 5, 5 11. 5, 11. 5, voilà. 11, c'est le score jusque-là. Qui évolue oui. euh, en dents de scie. Mm. Parce que le score évolue en dents de scie. Oui. CMT, de Nyon, à Ben Nukisni, euh, Wala Redjouf, Nyon, il commence à Mais le basket, ça peut évoluer à tout moment mais les filles de basket ont plus, les CMT ont plus de qui vient de marquer deux points. Ça fait déjà, on est à 13-5. Attention, une bonne défense. Une dis bonne défense. que le numéro 11, c'est la meilleure contre contreuse champion national. Tout à Donc c'est la meilleure joueuse. Elle vient de Cabrousse. Vous voyez qu'elle a eu à faire ses débuts au niveau de Cabrousse Basket Club. Aujourd'hui, elle vient. Elle est actuellement sollicitée par beaucoup de clubs au niveau de Dakar. Des Les grandes équipes qui font la fierté du basketball sénégalais. Donc court après elle. Coach, ce contre est juste exceptionnel. C'est des images qu'on ne voyait qu'en NBA. moi Là, je vois un contre, mais très euh, euh, rigoureux. Oui, oui, oui. Elle tire encore. Balle ratée. Rebond. Mabintou. Alors elle empêche la le de balle. Donc là, c'est certain. Entre deux. Voilà, ridouf nous ngi noonu di Il n'y nañu bal bi CMT ñu ngi dem. CMT attention une bonne défense de la ridouf qui s'interpose Gérard bal le peut-être lancé et il y a une faute. tous voilà. dafa ragal nous contre parce qu'on a dit en face d'elle elle avait la elle a la meilleure contreuse du Sénégal. celle qui a fait souffrir tous les pivots du Sénégal. donc elle a une détente verticale extraordinaire. donc c'est le numéro 11 de fait. donc voilà. parfait. parfait un panier propre. 3 5 c'est un panier propre, coach. C'est un panier propre. Oui, oui. Elles ont eu le temps de. Elles attaquent les cerceaux. Attention. Attention. Ah, il y a une joueuse euh, qui est à terre. À terre. Suleiman 15. Voilà, peu New York. New York, auditeur. 15 New York, New York sur Facebook. DJ Sekep. DJ The Game ñu ngi koy siyaar ñu ne ko mu partagé. ndeysaan li nga reportage bi. Lari Diouf dem nañu pañe la oh. manqué na ko. Lari Diouf euh, manqué nañu pañe bi. manqué nañu pañe bi eh, beaucoup de pañe facile. beaucoup de pañe facile mooy pañe qu'il faut assurer faut marquer pour ne pas être distancé La meilleure contreuse du championnat se trouve au niveau de l'équipe du CMT. C'est le numéro 11 Moi, numéro 11 numéro 11 contre rek lay def. tout ku jël bal mu contre la Mohamed. 15 5 Attention, on retient les 3 points, sinon on Waron que 18. Mais pour le moment, le score reste 15 euh, à 5. Et Carbi. 15, 15, 15. Ah. 5. Voilà. Coach Balbi, de quoi perdre plus la puissance passe, là, ou la l'autre est retac. Ben en, en dessous des genoux, si bien que vous connaissez le tir. Et la fille n'a pas suivi. En tout cas, numéro 11, Bigarna Baïkhel. Machallah. Mais actuellement, on, si on ne fait pas attention, les gens sont prêts à débourser des millions pour la récupérer. Ah, non, Duc, Moukowoud. Mais c'est ah. tout le mal que je lui souhaite. Wow. Nañu nañ ko joxe million mu dem Mohamed. Waaw bu ba njabootam ndeysaan. <laughs> Dañuy bëgg. Dara Diouf dugal nañu. 7. Voilà. Dara Diouf ñu ngi. C'est jouable jusqu'à présent. C'est jouable. C'est au basket. En basket, tout est possible, coach. En basket, tout est possible. Mais basket, Sénégal, Côte d'Ivoire. Wow. 17 points d'écart. 10 minutes, Sénégal Dorco, ko remonte 20 points d'écart. Dans les lu am solo. coupe du monde. non ça c'était dans des Jeux africains de Caire de de Jeux africains Alger 83. Mhm. Côte d'Ivoire am Sénégal du à, aussi Sénégal, remonté Zaïre à 10 points d'écart. Mais basket, tout est jouable. Tout est jouable. Une seconde, Attention, panier raté. Panier voilà. Reçu cette fois-ci. Manque de vigilance au niveau du robot. Voilà. Le numéro 10 a bénéficié. Mort. Donc, les 10 derniers 4 ans. Voilà. 17-7. Le premier 4 ans. Wow. 17-7. Premier 4 ans score. 17-7 le. écart-bis. Ecarbi, 10 points là. 10 ah points d'écart. ma ne 10 points d'écart. ñu ngi ci euh, premier quart-temps bi jeex na. CMT bu daal di am euh, score bi nga xam ne 17 la Ndara mu am 7 boo ko xaymaa 10 points d'écart. 10 naa ne c'est trop mais c'est c'est rien parce que 10 points nga dóor 3 points 3 tirs de 3 points mu donc ce qui fait qu'il suffit que le gars nelaw de bien à la hauteur. l'instant, instant yi on a euh, discours coach à l'instant. parce qu'il faut qu'on se parce sache que le match n'est pas encore plié donc euh, l'arbitre, Diouf mën revenir à tout moment donc Larry Diouf dina essayer apporter quelque chose de nouveau c'est-à-dire que nous à à attaques comme ça nous en rétroviseur par rapport à l'équipe de CMT CMT il faudrait pas que nous nous à afficher un contexte de supériorité c'est vrai elle nous, favori mais c'est pas évident parce que basket tout est possible 10 points nekkul lu métti ci neex na euh, rattrapé 10 points nekkul lu jafe rapidement mën nga récupérer 10 points. mais rapidement il suffit pour assurer 3 tirs de 3 points ça fait 9 plus en défense ça fait 10 boo commettre 4 4 attaques donc en négocier on va récupérer 10 points. voilà donc euh, score boobu la ñuy seet la mi-temps. novembre, à la mi-temps, premier carton plutôt. Gis ni moo rawoon guub waa Lari ci waxtu boobee ñu gis ci euh, tribune yi moo ngi xumb di dagaan. waaw waaw vraiment la fête est yaa ngi wane seen bopp ci tribune lii lii dafa bokk ci fête bi. solo. les jours tekkat yi kenn ay kàddaa ñu ngi rivalisé Dadeur ah. macha allah tey basketball bi daal dina dajale fii ci stadium. lépp nga xamante ni aada la lépp luy cosaan lépp tey ñu ngi ko fii gis ci stade bi. tey les nawetaan ont passé les relais basket. absolument te basket bi nga xamante ne buñ ci bàyyee xel euh, lu mu ñu andi trophée moo a bëri

ñoo ngi wéyal li ñu bëgg mooy dugal ay pañe yu bëri waaw xale yu jigéen yi delloo buum ci boy boy ga ñu ngi négocier attaque bi attention attention ballon ballon peek ballon ñàkk nañ bal bi Lari Diouf démarre nañu dosaar numéro 13 bi ak dëgër bopp waaw noonu ba tey bëgg jàpp bal bi attention bal intercepté interception Attention, panier panier, Panier raté <laughs> Mohamed maladresse Mohamed euh, maladresse panier metti na. yomoul yombul. nga <laughs> boo C'est compliqué bon stressé c'est compliqué da à la vitesse de 200 km donc euh, c'est un peu compliqué le basket parce qu'il faut réagir vite à la seconde près parce que sans quoi adversaire ne la que que macha allah waouh tu as vu le numéro 11 mu wàcc au poste 5 balle perdue parce qu'on a eu à faire un, bloc, un boxing sur elle mu bëggoon renverser la fille qui était là elle n'a pas suivi. waaw coach li ma euh, jot euh, remarqué remarqué ci euh, premier quart-temps ñu ci deuxième quart-temps la première période nous avons gis ni boobu ba pas amagul panier 3 points. waaw mais actuellement gars yi négocié panier 3 points dinañu peut-être troisième quart-temps peut-être dinañu ñëw troisième quart-temps parce que mu nekk boo tiré 3 points rek sûr que bu dugul tu encaisses 2 points. voilà moo tax gars yi négocier préféré attaque 2 points mu gën wóor attaque 3 points. moo gën ñaar moo gën ñett bi nga manqué. waaw wallaahi tout à fait waaw. Niagana, elle fait partie des meilleures élites du Sénégal. Voilà, Niagana, c'est une fille aussi à encourager. Coach, centre coach coach lan waral CMT à chaque fois il am ay joueurs joueur, joueuses yu ràññeetlu lan moo lan moo indi Le CMT en fait centre là les enfants ont commencé à jouer depuis le bas âge foot. daa mel ni faute am na faute. waaw faute waaye elle a tapé moo tax les filles grandissent. elles sont dans le sang ils ont le temps de grandir donc ñun bah, depuis les étapes mini cadette junior ba senior donc dañ ko arrêté et c'est la même chose pour le centre Lary Diouf de lancer franc encore. c'est des points qu'il faut. Euh... Il ne faut pas manquer. Absolument. Il faut effectivement marquer ses points. C'est des paniers à concrétiser. Tout à fait. C'est le mal des Sénégalais. Raté. Le Sénégal, là où le perd, c'est les lancers francs. On tourne avec au moins 20 à 23% de réussite au niveau du lancement. alors Or que les, les ils sont prêts à 90%. Si que ça soit chez les, les Sénégalais le Sénégal n'est pas à droit à lancer Voilà. Pas nous avons une solution. sont dans la zone euh, de Laridjouf. waaw waaw. gars yi euh, coach gars yaa ngi xeex ñu ngi yoon bëre. waaw day am léegi ballon kan la dafa am alternance. waaw bu amee entre deux donc léegi ballon bi seen kii moo ko moom Laridjouf prochain la. aywa très intéressante, Elle est en masse, donc ça signifie quelque part aussi le sport et les décisions de paix. numéro 11 Bangok Pagné Dakoyam, Dedet, Balbi déedéet bal bi dafay dellu soit day Lari Lari Diouf mooy Mom Balba. Il n'y a pas de panier. Il n'y a pas de panier malheureusement et une remise pour Semté euh, ñu ngi noonu attention 3 points c'est manqué récupération pour tey 2 points. quel panier quel 2 points 19 19 7 my God. waay Mohamed c'est très joli ça 19 pour Semté et 7 pour Lari Mohamed lii dafa rafet. trop xale bi dafa daal di tourner. macha allah mu pivoter ci boppam. macha allah daal di sandi am panier bi. xale bi daal macha allah wane na boppam. Voilà, nous sommes ñu nous ba sommes ñu partenaires. partenaire. Uh-huh. continuer la défense. attention Moïse Lenko, voilà plus panier. plus panier. Ah, marché ah un pas de plus. malheureusement malheureusement.

Nous avons def ay pour euh, booster le basketball local quelle défense de CMT. Nous gis ni ñom dañuy intercepter ballon non nous ci kaw terrain la amul sa ce qui fait que Nous, avons fait rek mais les filles sont très intelligents. jouent avec deux en de deux y de sortir y a deux personnes qui peuvent sortir là-bas mais

passe bi rafet na mais coach à un moment donné coach bi day ci match non coach bi la falé parce que coach bi la faale match bi mu lay emballé waaw bi tu donnes des consignes tu mets la pression sur les joueurs comme ça tu mets la pression sur l'équipe adverse absolument euh, coach amna li nga xamante ni la fi ci Ziguinchor moy tagat gi ñuy tagat ndaw yi tay amnañu ay pépites yi nga xamante amnañu yaakar ci ñom espoir lañu pour basketball national wa c'est vrai parce que Ziguinchor hormis Dakar c'est la deuxième région la plus basket du Sénégal. Ouais. Parce face c'était Dakar, c'était saint mais la tendance maintenant même à Kaboul, a aussi, partout on joue au basketball et même à Gonob on joue au basketball donc ça c'est que les données ont changé il y a une politique promotion qui xam de la ligue moko vraiment pour dans le cadre de la formation des cadres dans le cadre mais tam coach est-ce que jotul tam ñu mettre à la disposition de ces jeunes euh, des infrastructures de qualité pour nous mener à exprimer wu. suis pas solo Mohamed. mais damay rouge parce que j'ai fait le tour de l'Afrique. a y y y a ngi yoon de Julasso. waaw wow. 3 points. 3 points. 3 points pour CMT 3 points. Waouh. coach as ci euh, infrastructure parce que le Sénégal est la nation la plus titrée on n'a qu'une seule salle de basket quand vous allez au Mali, il y a 5 salles de basket et le, basket, le Mali n'a gagné qu'un seul, trophée continental. Le Sénégal en a gagné 17. Il faut que Kilifé nous batte Nous bu multiplier cet effort sur l'infrastructure, le score a évolué le CMT on est à 22

Et toog raja c'est parti lancez franc. raté raté. li la wax sénégalais elle ne travaille pas les lancez francs. il faut que nous le ci Oui, Oui, oui, mais coach lancez franc boo koy gis que nous lu yomb. mais il faut c'est comme le penalty. yombul c'est comme lancez franc c'est comme le penalty Beaucoup ko liggéeyul doo concentration la waaw il faut beaucoup travailler plus et mieux que les autres. les lancez francs débordement.

extraordinaire. C'est la meilleure joueuse au poste 4 au niveau du Sénégal. Elle fait 100% au poste 4. moo ci kenn. xale bi day day dagg caax. dem na kii ab lamset la boo. elle va marquer c'est sûr il est très galvaudé. ci Mohamed kii la yor. kii day dagg caax yi kii lamset la yor Mohamed. la mais le numéro 11 c'est la meilleure joueuse au poste 4. saa ci kanam lu mu fa tiiree rek mu ñaar loolu boo ko mu jàpp ci ballon rek mu tiiree rek benn ka gis nañ CMT génne def nañ une défense 3-2 ok ubbi nañ. Daara Diouf gëj nañu marqué. waay waay. attention. oh magnifique. magnifique magnifique quelle spontanéité. oh quelle oh, spontanéité. elle a tiré en catastrophe. Oh, oh oh oh, oh. Oh, 25 sur 7. faute mais eh, xale bi dañ ko annulé wala. faute y a ah, tiré tiré de maillot. mais coach coach panier bi. Mohamed panier bi rafet na. panier bi dafa à la parce que a évité le compte... bu contre Bayenio... ngi ah. ñëw mu gis loxo bi rek mu mu ci ah, deux points. ça c'est de la spontanéité Mohamed. sortie de balle. CMT CMT taxaw avec une très bonne défense une défense solide. très solide très agressif en défense. qu'est-ce qui se passe. Il y a changement. Il y a une joueuse qui sort. Donc euh, voilà. Mais d'un corona avant. Parce qu'une fois que nous découvrons le chrono, on a des changements, ça pose problème. le balle. Ballon, la réduit. Elle va tirer. Deux points. Mais la aussi, elle est en train de remonter la défense. Une défense très agressive. Mais attention, numéro 6, il faut Yéou. C'est dommage, pas la On va récupérer. La mêlée. Comme entre A, heureusement, elle a libéré là-bas. Là, la bagarre sous la raquette. Quelle bataille, quelle bataille quel bataille voilà. Ah. Joli panier pour la Réjouf. Le CMT traverse le moment de... 25-12. Waouh. Le sport qui évolue petit à petit. Période de flottement en CMT. Attention, période de flottement en CMT. Parce qu'elles ont encaissé 4 points en moins de 20 secondes. Ouais. Faut nous Bob alors. 25-12. 13 points d'écart. 13 points d'écart. Mon guignol, écart barri waaw wàññeeku bu baax a ñoo ngi ñëw waa Lari Diouf ci waxtu boobee waa CMT ñoo am lancé franc ndax ñu xool ndax nañ am ñaari point yokk ci. waaw on verra de toute façon. ñu xamal ni basketball dafa wute ak football. waaw ak a wute. Mohamed lu ne dafa wute. ndaxte benn Souleymane. elle a reçu le premier panier. C'est la capitaine de l'équipe. Voilà. Am nga ci basketball 40 minutes la ñuy de football. 40 minutes yoyu so amul patience day mel 2 heures de temps la. day mel ni 2 heures de temps day alors que football 45 le fois 2 mu la 90 90. waaw waaw. mettre un changement numéro 6 bi à Numéro 4B, Dougoussi, côté CMT. Sortez les balles. Ballon CMT. Il y a pied. Donc, on a coulé le ballon. On a joué dans sa boum. Vous perdez le ballon. Marché amna. C'est discutable. Mais il y a marché. La bille a raison. Mais elle a marqué les pieds d'appui, elle n'a pas levé les pieds d'appui, gauche. Mais c'est discutable, donc l'arbitre a toujours raison. Donc il y di aussi ñi ñuy déglu ci 89.3, remercier équipe technique bi Ahmed euh, Sarr qui dit euh, Marietou Sissé, euh, Sadio Famara Goudjabi, il ñi a euh, mais attention ça est en de jouer avec le feu parce que la menace numéro 4 est dépassée, par les événements. Ah Elle commet beaucoup de fautes. Elle ne parvient pas à remonter la balle, si bien que quand la balle quitte pas la zone arrière pour venir en zone avant, donc il n'y a pas possible de scorer donc vous voyez que y a trois pertes de balles donc le CMT marqué parce que là zone mu a attention la Diouf nous attaqué attention panier manqué manquer. ou faute amna coach ni bénéficier euh, lancer franc Dans parce que CMT waaw commencé afficher complet de supériorité et le 14 n'avait pas sa raison d'être le 4 n'avait pas sa raison d'être si bien que actuellement les gens ont des problèmes pour vous ballon en attaque la sortie de balle du les les spectateurs auditeurs dans les îles dans les Kalounaye dans le Bignona dans le Kassa dans partout dans la Casamance panier quel panier deux de plus attention attention il y a un problème de sortie de balle vous avez vu donc le président est très haut mais ni c'est loin d'être terminé. mu ngi a de. turbulence ma changé. attention ah. problème le numéro 4 ne permet pas de sortir la balle. Oh, oh. si bien qu'elle perd beaucoup de balles en zone avant. 26-16. score bang évolué. deux points manqués. attention. tolof 10 points d'écart ñoo ngi doxal CMT ñu ngi ut solution do sa numéro 4 jox nako partenaire am attention amna lu xew daf ko la ci gannaaw waaw daf ko bu wax la mais attention xawma dina la parce que bo defé 5 fautes, 6 ème fois dina ka attirer attirer waaw bo xawma ñaata fois la faute clé voilà CMT donc day am 2 lancers francs parce que ah, la Diouf def nañ plus de 5 fautes toutes les fautes maintenant c'est 2 à tirer au delà de 5 fautes

monsieur wa ligue de taekwondo aussi ñoo ngi amal liggéey bu am solo. waaw ndaxte tay ñu ngi doon euh, tagat ñi nga xamante ñoy arbitre yi mu nekk li nga xamante tam il faut ñu saluer ko. c'est une chose vraiment qu'il faut saluer. te lii day tax ñu booster. Il sport yi nga sports qui xëy na voilà, ko. wala wala euh, siwul football. au niveau local. Et day tax ñu mëna détecter ay talent ñu mëna représenter Sénégal au niveau international. li ma ci xam mhm. parce que c'est vrai parce qu'il faut faire la promotion des disciplines des hérités comme le ko voilà donc euh, là encore c'est une faute de faute de attirer toutes les équipes ont commis plus de 5 fautes. toute fautes est attirée. yaa waaw le score évolue petit à petit. Dari Diouf dafa bëgg a dellu si. Diouf bëgg na dellu si. 16 26 16. 3 marqué. magnifique. là je te waxoon na ne ko fait partie des meilleurs pointeurs du Sénégal. magnifique CMT qui réplique. attention balle perdue mauvaise conduite de balle. mauvaise conduite de balle. voilà voilà. Elle a voulu attaquer les cerceaux, or qu'elle n'était pas en position de la balle. Si bien que ça pose problème. Donc il faut avoir ballon après qu'elle attaque les cerceaux. Moi, je veux accompagnement les cerceaux attaque. Tayoul ci mbir yi. Tayoul ci la voilà dafa a jël elle a elle a mélangé vitesse et précipitation. tout à fait mu nekk li nga xamante ne voilà, même petit basket, même petit footballeur. Il explique 1 minute 28 euh, secondes. 13 points d'écart. Nous sommes à la 9e minute. Nous sommes à la 9e minute. Donc 1 minute 15 secondes à jouer. Pour nous, à la mi-temps. Attention, 3 points.

Voilà Ridjouf, attention attention Manes Bangino, ngi par di bi attention panier am mais le match n'est pas encore plié parce que tout est possible parce que c'est vrai CMT moins avance mais la rive est en train de riposter timidement ci vois tout beau Nous une délégation une délégation pour ak monsieur le maire le député maire Abdoulaye Baldé

monsieur le maire Abdoulaye Baldé. forte la délégation accompagné d'une forte délégation. Nous nous, le public. délégation à la comme CMT avantage CMT avantage tout à fait nous sommes à la mi-temps. À la mi-temps. Coach. Donc il y a une pause de 10 minutes. Ban première mi-temps bi. Wa première mi-temps de nous vraiment euh, CMT a confirmé toute sa suprématie. Donc elle a montré que elle n'est pas venue au hasard en première division. Elle a montré qu'elle avait le potentiel, elles ont le potentiel. Et ensuite, tout ce qu'il faut vraiment pour une équipe méritante qui évolue en première division le coach Paul def na par hasard première division Confirmer seen statut équipe première division l' équipe est une équipe très jeune donc amaguñu expérience donc j'espère que euh, mën nañu yaakaar que vraiment bu nekkee noonu parce que j' espère y' a au moins un écart de 10 points et j'espère que la match est en principe. merci beaucoup merci beaucoup. ñu bàyyi la nga nooy ñu bàyyi Waouh, merci coach jërëjëf. aywa jàngat yu am solo Souleymane. Mohamed euh, ñu gis ni euh, niveau bi. Uh-huh. c'est vrai que xalé yi woné nañu seen man man té li ni mel dañ ko wara a rafetlu ndaxte.

Euh, les officiels merci beaucoup Mohamed Zania, merci à tous les téléspectateurs qui nous écoutent on va aller du côté de la régie pour euh, voilà des services euh, commerciaux donc la page publicitaire et puis on vous retrouve juste après pour la deuxième partie donc de cette finale qui repose Larry Diouf à donc CMT une page de pub et puis on revient juste après. said do fi frag, fake do fi frag, none. Yeah, hey, and it do fi frag, snitch do fi frag, none. Yeah, my gun for life, someone said wow wow. Jolly jolly feast, feel. Moet maar die nou, cause je lijkt naar low. Vind je op een gamma niet, dat is mijn lille, ey. ak jàmm ci Kër u lay seen transfert d'argent di gën a wóor gën leen a jege te gën a jàppandi Kër Oulay moo leen di yëgale inauguration Ta ay buntam lundi 12 juillet 2021 Kër Oulay dafa ñew ngir noppal leen waw noppal leen moko ko ci bép transfert d'argent bu ngeen mënti jublu mo xam muy Orange Money Free Money Ria Eco Ecobank Baobab MoneyGram Nafa Wave Western Union ak yenen xétu transfert su fekkee né da nga bëgg gis lu mës gis ci wàllum transfert d'argent na nga téwé waw na nga téwé inauguration Kër Oulay Kër Oulay nekk ca route du rond-point Bella Ziguinchor jakarlok restaurant Chez Karim seen téléphone du 33 980 94 08 36 wala 77 360 83 57 76 439 48 36 Que Oulay votre transfert d'argent le plus proche de vous sécurité proximité et fiabilité Thank you. FM

feggoo ci ak Mouhamed Sagna ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp sànq ci première partie bi àndoon nañ ci ak coach Yahya bi la yoon coach All ñu ngi lay dalal. waaw maa ngi leen di nuyu di leen sargal aussi di leen sant si euh, invitation coach All nan nga gisee match bi sànq ba tey gis nañu euh, ñaari équipe yi ku nekk yaa ngi xëccoo gis nañ ni ci fin euh, lii di ci mi-temps ñii di waa Lari Diouf même su fekkee ne mëne woon nañ leen au score mais dellu si nañu. am nañu yeneen argument te bëgg nañu dara. waaw euh, premier quart-temps bi Dari avait beaucoup de difficultés pour marquer des points parce que vous euh, bu CMT bi euh, dafa jouer une défense homme à homme haute. Donc bien vrai que Larry a des arguments parce qu'il a des joueurs qui sont techniquement bonnes. Mais malheureusement, c'est au niveau de l'organisation offensive nous donne flancher parce que le constat qui a été fait moi que ni Daridouf, Larry nous euh, tout leur jeu était basé sur le 1 contre 1 euh, c'est ce qu'a compris le coach adverse donc il a fait une défense homme à homme très haute mais une fois arrivé en bas il parvenait aussi à alterner et une petite défense de zone. Chaque fois que quelqu'un avait la balle, elle parvenait à en s'en sortir et tout un chacun reprenait son vis-à-vis direct. Mohamed Sanya, euh, concrètement, qu'est-ce qu'il faut Quel est le discours qu'il faut euh, pour que ces jeunes de la Diouf, nous le match en possession Bon, Diouf, pour que nous mènent le match en possession, il doit falloir nous ramener que l'équipe CMTB elle est très rodée. C'est une équipe qui joue en première division, qui a au minimum en ce moment, au moment où je vous parle, 14 matchs en jambes, alors que Larry Diouf n'en est qu'à 3 ou 4 matchs de deuxième division. Donc c'est une différence. Donc euh, euh, Larry Diouf, ce qu'il qui avec son rythme. Nous ne comprendre, hein, c'est des jeunes. Mais face à une équipe très aguerrie, il leur sera très très très difficile parce que l'équipe de SEMTE est prête physiquement. Donc pour que Darudou puisse revenir, il doit falloir quand même poser cette attaque. Poser cette attaque, ce qui leur permettrait d'avoir moins de pertes de balles. Au moins, essayer de faire circuler la balle, avoir des attaques longues qui vont durer 15 à 20 secondes avant d'essayer de slalomer et aller au panier. Mais malheureusement, nous à chaque fois que l'équipe avait le ballon dès qu'elle franchissait la zone avant règle aussitôt c'est une seule joueuse qui prenait son euh, et essayait de pénétrer malheureusement ça ne réussissait pas bon n'ai pas compris aussi pourquoi le coach n'a pas essayé de les tempérer bon au deuxième quart-temps il y a eu un changement quand même mais ce changement aussi est dû à une chose parce que CMT aussi avait fait sortir ses cinq majeurs. Donc c'était des joueurs qui étaient sur le banc, qui n'étaient pas trop prêts pour affronter l'équipe, une équipe déjà rodée qui était sur le terrain. Dans le temps, euh, Daridou profite aussi occasion Bobo avant que nous ne di nous nous ne ay rien. voilà dans le monde, nous mais quand quand euh, quand le coach adverse a compris.

boo si Sénégal bi amul que dañ lay wax óol soo nee óol rek dañu c'est un tireur de trois points bon mais le le conseil hein, il est général ah il est général Vous seetee même dans nos équipes nationales Amatounou, ces deux c'est ces ces joueurs tireurs parce que lan moo indi loolu aussi euh, pendant la formation les gosses n'ont pas suffisamment de matériel didactique qui leur permet de faire des tirs, beaucoup de tirs. Bon, ici, même quand tu fais des tirs, il doit falloir aussi nous tagarder une structure qui te permet de pouvoir être à l'aise réceptionné réceptionner et tiré dans de bonnes conditions. Absolument, absolument. Euh, Mohamed Sagna, l'élève Tamer Serlou, au-delà des trois points, ou bien en plus des trois points, il y a également les lancers francs. C'est toujours euh, de manière maladroite. Pourquoi Waouh Lolo, on va en parler au niveau de la direction technique nationale. Ça, Lolo, moi. Je Même rappelle, coach euh, Paul Wali vous êtes le formateur des formateurs. Oui, en effet, je suis formateur des formateurs, je suis deuxième degré. Je fut directeur technique régional pendant au moins 15 ans avant de céder à Wali, qui est mon jeune frère, qui est très talentueux aussi, qui a beaucoup d'ambition. Et là, on travaille en collège, quoi. Donc, La question des lancers francs. Je disais, par rapport aux lancers francs, il doit falloir aussi que Magni nous dès d'elle dans la petite catégorie. Parce que le gestuel, il est très important il est très important. Vous gisez les boys actuellement, quand tu les vois tirer, tu te poses la question à savoir Fandani Djangé Basket. Mais aussi ça se comprend, parce que le matériel didactique n'est pas adéquat, parce que tu vois des enfants, quand, quand, quand un enfant commence à jouer à l'âge de 8 ans, on lui donne un ballon de taille 7. Tu vois, le ballon est trop grand, donc il faut obligé de dire que tu vas le faire. Donc déjà, l'eau, c'est des facteurs de contre-performance par rapport au tir, parce que le ballon est trop lourd pour l'enfant. Bon, au fur et à mesure que l'enfant grandisse aussi, vous continuez à garder ce gestuel-là. Bon, après, on me dira que ça, devient, parce qu'une erreur longuement répétée devient un style, ça devient le style. Mais euh, par rapport au tir, c'est parce que aussi, moi, quand je me promène, je fais le tour des écoles de basket ou des équipes, je vois jamais qu'on introduise le tir dans les séances d'entraînement alors que Niki, chaque séance d'entraînement doit avoir un, au moment du repos ça ne doit pas être des repos euh, passifs mais ça doit être des repos actifs donc les joueurs doivent tirer tirer tirer tirer. tirer parce que tir yi ngay wax nonou mhm. man de mom sama xel dem ci football. waaw man nan nga fa bëgg wax. ay lancer bon bon tir tir au basket quand on dit tir c'est shooter. Ouais. c'est tenter le panier. Ah. ah voilà parce que c'est vrai que niki bon en terminologie amna ay termes yo xam ki kii c'est euh, dafa adapté wu c'est équipe mais les définitions diffèrent. absolument les définitions diffèrent. absolument euh, Mohamed Sagna jamono ji euh, joueurs yi ñoo ngi waat ci parquet bi li ñuy def mooy tàngalaat yaram yi daal di échauffé wu ngir mën a dugg ak benn dynamisme boo xamante ni moom moo leen di jàppale. ànd ci match bi ba def li nga xamanteni loolu lañuy xaar ci ñom actuellement lan moo wara doon euh, c'est-à-dire euh, gaddu coach yi ci ci échauffement yi wala bala ñuy dugg ci deuxième mi-temps waaw parce que euh, l'échauffement il est très important parce que ça prépare le corps aux exercices yi ngay def dans le foot donc bo sété quand on va à la mi-temps vous avez 10 minutes de repos so soo fekkee ni kii coach bi dafa toog noonu rek di waxtaan ak ñoom mais les muscles se rafraîchissent muscles dañuy les muscles sont crispés dès que mi-temps minutes pour tu war nañu libérer joueurs Nous parce que déjà tu vas changer de camp tu vas changer de panneau. Donc il doit falloir que tu t'adaptes par rapport à ce panneau-là. Mais ce que tu as téye foofu ba arbitre bi woote soo euh, les premiers tirs la plupart du temps dañu tu di raté adapté alors qu'on doit s'adapter justement euh, avant le démarrage de, la partie. Donc Lolo, Justement, justement. Wow. Chose, chose, chose normale. Euh, déficit bi ñu nemmee ko ci wàllum infrastructure parce que bu ñu buggee tey euh, Sénégal mu euh, garder sa place ci li nga xamante ne mooy trophée yu muy gagné au niveau international il faudrait que ñu liggéey ci base bi. parce que boo xoolee te équipe nationale bi am na ñu jëm mag. waaw dañuy jël ay relève. Ah, relève la ñuy andi. donc relève boobu ñu amul infrastructure de base yi nekk jafe-jafe ban appel nga am ci wàllu boobu waaw c'est loolu tamit dinaa see parce que je veux dire, c'est que j'ai kii euh, short par rapport aux infrastructures de basket ñun ñoo tardé Hein. parce que moi je fais presque le tour du Sénégal presque tout le temps Mais Kolda bi dernièrement rek avons une équipe. équipe, euh, am commencé à pratiquer le basket euh, comme on le dit mais boo demee Kolda actuellement nous avons au moins 6 terrains inoccupés alors que Ziguinchor il y a un terrain ñoo fi un, budul c'est quoi le terrain de Néma c'est son bon terrain ce n'est pas des terrains qui sont homologués pour des compétitions appartenant à la municipalité je veux dire Le aussi c'est Larry Diouf euh, terrain Petro comme on l'appelle euh, non, mais c'est une infrastructure d'un établissement. Parce que les écoles sont prioritaires. Et pendant les heures de cours aussi, les gens ne peuvent pas se permettre de luxe d'aller s'entraîner. <laughs> Donc, nous, hormis ces trois infrastructures-là, pour aller plus loin, moi, quand on nous a fait le Dakar Arena là, j'ai eu à interpeller le président de la fédération bon je me ko gouvernement. Maniko Niki, mais man man vision Je suis ma jaaxal pourquoi vous n'êtes pas parvenu à convaincre le ministre et le gouvernement pour dire 30 milliards pour faire ko ci infrastructure mais su fekkoon ni dañu jëloon 1 milliard bu

leen fii sànq ba léegi deuxième mi-temps bi nar a dooraat ñu leen di xaarloo ngir euh, ñu mën a def nuyoo yi defe naa aussi mënoon nañu bàyyi match bi woy parce que ñii échauffé woon nañu ñoo ngi ñu yeggali match bi benn yoon loolu mooy dëgg li nga wax man je suis totalement d'accord avec toi parce que un compétiteur mënul dem ba yaram bi tàng rek nga arrêté ko brusquement ensuite pour jël benn temps boo xam ne kii dafay ëpp sax mi-temps déjà mi-temps bi déjà 15 minutes. et quand tu viens pour euh, présenter ay autorités yooyu nañu match bi match match présentation et d'aller faire. Voilà, mu non mais même pour faire des politiques là maintenant. non am monsieur Baldé voilà parce que non seulement euh, yow tax ñi ñëw. waaw donc coup d'avant bi war na ko fi moo ko war a joxe. muy dëgg loolooy dëgg parce que déjà boo seetee 19 heures la ñu waxoon après ñu ni 19 h 30 ñu toog di en fin de compte 20 h taxul mu ñëw ñu joué waat ba àgg nag léegi si digg bi à la mi-temps si la door ak agsi defuñu présentation yi période boobu ñu bàyyi ba joueurs yi échauffé wu ñu arrêté waat leen pour defar présentation monsieur le maire nag dama day wax ni yow yow sportif nga monsieur le maire sportif la xam naa ko nous avons grandi ensemble il a toqué aussi au ballon de basket hein Absolument. Ah oui, oui, il a toqué au ballon de basket. Voilà. Donc il fut un bon, un grand sportif et il l'est encore. Uh-huh. Donc moi, je les exigences du sport, nous là, politique bi waru ko nga monsieur le maire monsieur le maire nous nañu ko indil. da monsieur le maire nous sommes. indil. indil monsieur le maire monsieur le maire Abdoulaye Baldé. fekkente ni mën na yegg si ci plateau euh, GMS mu am ay yi nga xamante ni dinañ ko wéccoog moom. ah waaw loolu nag daf ko luko war la sax luko war la fam da waré mais nag il faut il faut signaler la présence euh, de l'équipe euh, masculine de euh, l'université Assane Seck bu Ziguinchor sànq bu ñuy dugg si il y avait un bruit bi nga xamante ne xam deuxième match bi day ala daw me waaw dina ala daw me nag match bu neex lay doon xam nga parce que ce sont les deux équipes là qui ont la chance de représenter la poule le pour la poule B, dans la zone pour les phases qualificatives de montée en première division. Et jouer nous en championnat déjà allé. Larry Diouf a gagné par 3 points d'écart. Ouais. Donc nous sommes des finales. match de revanche Match de revanche la Waradon. Match de revanche la Waradon. L'université de Warul mm. Mais Larry Diouf aussi day def day wané ni ki ah, ma en tout cas ce sera une finale que vous allez vivre en direct euh, de GMSFM la 89.3 et sur euh, notre plateforme digitale euh, la page Facebook là xëy le maire rapidement. absolument absolument club ñi nga xamantene ci waxtu bi ñom ñom 34 18 mu nekk ab score bi nga xamantene comme euh, coach Ndiaye ko waxee en basket tant arbitre tout est possible. tout est possible tout est possible tout est possible mais pour man nak score bi dafa faible pour SMT ah hein. Larry Diouf mun naa comprendre Larry Diouf mun comprendre mais pour le mom score bi faible parce que même dès le premier quart-temps joué nañu presque 2 minutes 27 secondes panier alors que ni semte normalement bu de ak ay équipe yu deuxième division su fekkee ni bon depuis le en ce moment ñu en fin de saison mais war nañu leen war nañu au moins deux points minutes parce qu'en en une minute deux points minutes minute? non déedéet xam nga lu parce que attaque au basket 24 secondes Là. ah bon c'était mais si une équipe du en 24 secondes donc en 10 secondes 12 secondes ça nañu pas bi donc si benn minute di 4 ou 5 attaques. donc su quatre cinq attaques yow boo su fekkoon ni da nga siy dugal benn rek suñu mi-temps wee donc war nga am 40. macha allah waaw parce que c' est c' est 20 minutes. ça c' est mathématique Souleymane. <laughs> absolument c' est mathématique. non non lu tax mu may neex. waaw parce que damay fàttaliku ñun suñu jamono. Uh-huh. ak ñoom Étienne Préra. ñoom Raymond ñun dañu la ñu tegoon suñu objectif. Uh-huh. mooy que équipe bu dugalul. 80 points dont nous Parce que nous, on se disait une chose. Moi, que chaque minute, on va marquer le minimum de deux points. Donc, trouver qu'il ni a nañu ba c'est 80 points dans donc avec les trois points aidants à yooyu donc on est arrivé à 90, 98. mais les gens mettent. na pour mais il y a du travail à faire alors. Waouh, waouh.

Monsieur le maire euh, Abdoulaye Baldé, que nous allons recevoir certainement d'un moment à l'autre. Monsieur le maire Abdoulaye Baldé, on va recevoir le maire euh, Abdoulaye Baldé sur le plateau du groupe euh, Média du Sud. Oui, le maire Abdoulaye Baldé à l'instant sur le plateau du groupe Média du Sud. Monsieur le maire qui va échanger avec nous, notamment sur cette finale, sur cette fête du basketball local, mais également sur les projets, mais également toute la politique politique infrastructurelle qui est en train d'être menée euh, dans cette ville de Ziguinchor. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très contents de vous recevoir sur ce plateau et euh, nous vous félicitons parce que c'est un travail aujourd'hui qui arrive à son apothéose. Vous êtes un homme heureux, complet quand vous voyez toute la ville de Ziguinchor réunie ce soir. Je suis très heureux. Je voudrais vous féliciter, féliciter le groupe GMS, remercier mon grand frère Al-Sassar qui me suit souvent, qui a compris l'importance de cette activité mis à la disposition l'ensemble de équipements pour transmettre en direct cette grande manifestation. Aujourd'hui, je suis complet, homme complet. Cette communauté basket est aussi comblée. C'est une belle fête, c'est un début, c'est un bon début, je pense. Je voudrais tenir à remercier, à féliciter le président Silibé et l'ensemble des acteurs du basket dans la commune. Ziguinchor a toujours été une bonne de basket. Je pense qu'il faut que cette tradition-là puisse revenir et nous allons nous avertir à ce que ça devienne Alors, monsieur le maire, une petite question par rapport à l'infrastructure qui est un peu petite, euh, qui ne peut pas contenir le maximum de personnes. Qu'est-ce que la mairie compte faire pour pouvoir donc euh, créer d'autres infrastructures Justement, j'en parlais tout à l'heure dans une, un de médias, un de vos concerts. Je lui disais que c'est les infrastructures qu'il faut maintenant euh, ouvrir un chantier. Donc vous savez que nous avons, sommes en train de réhabiliter le stade, euh, euh, euh, le stadium municipal au niveau du CDF, nous allons le réhabiliter. Nous allons construire aussi 8 terrains de basket dans différentes communes, dans différents quartiers de la commune. Mais le, mode c'est la construction du Zig Nous avons une sorte de Zig Arena. Une Zig Arena avec un terrain de basket, euh, un terrain multifonctionnel couvert qui aura une, plus grande capacité, mais aussi qui donnera euh, beaucoup plus de commodité à ce qui s'adonne à cette difficulté. Au total, c'est 8 infrastructures de proximité. Voilà, il y a huitième pratique, même parce avec l'association internationale des maires francophones, nous allons nous construire les huit. Pour la mairie, on, a déjà euh, la construction d'un plateau multifonctionnel au niveau en face de l'université à Kenya. Mais aussi, avec nous allons réhabiliter le stadium euh, le stadium euh, va euh, Nous allons rebaptiser ce complexe au nom de Suleiman Dimitri euh, c'est au niveau du euh, euh, statut Pedro Gomis mais aussi nous allons faire de telle sorte que euh, la construction de Ziguinchor City Center, qui est c'est une infrastructure qui euh, va euh, donner un financement de plus de 1 milliard 400 millions, donc qui va être dédié au, au sport, il y aura le basket, il y a aussi le sport de combat et l'ensemble des autres disciplines. Donc, nous avons déjà le financement, l'entrepreneur a déjà été choisi. Mais dès la saison, la fin de la saison, depuis les travaux vont démarrer, ça va s'occuper au niveau de la baie de Goumel à, l'emplacement qu'on appelle la poussière. J'ai discuté avec un ami récemment, un collègue journaliste, il me disait que le maire Abdoulaye Baldé actuellement en train de faire feu de tout Il est en proximité avec les, la, collectivité. Euh, monsieur le maire, vous êtes candidat à votre propre succession Bon, ça, je ne veux pas le dire. Vous savez, je viens, j'appartiens à une coalition, j'appartiens à un parti politique. Et nous venons de tenir une grande réunion tout à l'heure de l'ensemble des responsables de la coalition présidentielle. Nous sommes en train de définir des stratégies. Mais euh, je pense que de tout le mandat de maire, les, les, huit derniers mois sont les mois qui m'ont le plus marqué. C'est les mois où j'ai encore, vous savez, avant j'étais maire, euh, mais j'étais aussi ministre et activé des fonctions je prenais beaucoup de temps qui me permettait pas de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais depuis euh, la pandémie du coronavirus, quand je suis venu ici, je me suis euh, rendu compte qu'un bon maire, c'est un maire qui était proche de ces populations. Donc je fais la proximité, euh, je vois plus les réalités sur le terrain, je, je, mesure plus les enjeux locaux et ce qui fait que bon, je le pique vraiment à la proximité, ce qui a été mon fond d'air au début. Euh, et, donc euh, maintenant, bon, euh, pour ce qui concerne les élections, c'est le président de la République qui décidera et puis dans le cadre de la grande majorité, on décidera comment se partager les responsabilités. On, l'a compris, ce n'est pas sur ce plateau que vous annoncerez votre candidature, mais dites-nous, avec cette recrudescence des cas de Covid-19 au Sénégal et cette variante Delta, pensez-vous pour continuer euh, à permettre ces rassemblements bien quel accompagnement faut-il apporter pour euh, qu'on ne soit pas dans ce qu'on a été il y a quelques mois oui, je pense que c'est une, excellente question donc, euh, que vous posez. vous savez que depuis quelques temps, nous avons une flambée de cas de coronavirus liés aux, variant variants Delta. Et euh, je pense que cette, troisième phase est beaucoup plus foudroyante que les autres. Il y a une multiplication des cas de coronavirus. Et euh, ce qu'il y a de faire, c'est de continuer à faire la sensibilisation, de continuer à prodiguer des conseils de continuer à respecter les mesures barrières, mais aussi de faire de sorte que les rassemblements soient le minimum, soient minimiser, de manière à préserver la population des, grands rassemblements. mais aujourd'hui, je pense que les jeunes ont plus ou moins pris Absolument. quelques dispositions pour que euh, les mesures barrières puissent être respectées, que ce soit dans la fête, mais aussi en respectant les mesures de santé. Nous vous remercions, monsieur le maire. On, on vous laisse poursuivre la deuxième partie et euh, suivre également l'autre finale chez les garçons. Merci, grand bravo au groupe GMS. Merci beaucoup. beaucoup. Mes remerciements au grand frère à la Kamsar et, nous je souhaite une bonne chance. Merci, monsieur le maire. Abdoulaye Bandé, qui est accompagné d'une forte délégation. Dans la délégation, on peut citer le maire de la ville de Bignona, hein, oui. avec Kétia. Nous avons aussi le maire de Dignaki, Moussafa Lodjata, qui était donc ancien ministres qui euh, fait partie de la délégation qui a accompagné le maire de la ville de Ziganchor, Souleymane Diallo. Euh, Mohamed Sagna, on, était euh, dans <laughs> une euh, interview qui nous a fait oublier un peu ce qui nous a amené aujourd'hui ici. Le direct, c'est ce match qui oppose euh, à donc, CMT. CMT qui mène toujours devant. Larry qui essaie de recoller au score, mais jusque-là sans succès. Ça sera compliqué, il faut le dire, parce que cette équipe euh, de CMT euh, Basket Club a euh, pris euh, une bonne initiative. Cette équipe est prête à certainement remporter euh, ce trophée, mais on verra de toute façon ce que ça va donner parce que, comme l'a dit le coach euh, en matière de basketball, tout est possible et on peut mener au score à la première période et être rattrapé à la seconde, c'est bien possible parce que le basket, tout se joue à la seconde. En effet, tout se joue à la seconde, mais avec précision aussi. Et le manque de précision, dit, si vous constatez, il y a trop de perte de balles. Donc, il doit falloir quand même nous régler Watt Lolo. Bon, là, je vois que Niki a démarré. Et Semte a repris sa défense homme à homme. Donc, euh, voilà septembre, ñu ngi doon taxaw Et nous, nañu coupe bi ñu dem la Diouf ci waxtu bi nous euh, ñu le score a évolué Nous ngi ci 37 18 le bi retourne. Waouh, Waouh, c'est si bi la Diouf benn lancer franc la dugal. attention ah voilà deux points deux points. panier cette petite fille là euh, elle a de l'avenir mais malheureusement c'est sur le point de vue taille lancement quand il manquait, mais elle a de l'audace et elle a une très belle technique et elle a des choses aussi que beaucoup de joueuses n'ont pas hein. la capacité de mouvoir pénétrer jouer le slalom de khadebo en donc contre na ko contre na ko c'est sa spécialité ça c'est ça Moi numéro 11 bi waaw numéro 11 bi mom. Mais c'est la meilleure contreuse euh, du championnat mais justement du championnat national de première division hein. machallah <laughs> voilà donc euh, c'est sa spécialité bu ngeen rek ñu recruter ko ah mais xam nga nak basket bi nak day évoluer de basket mom kenn momul kenn <laughs> C'est vrai que les joueurs se vendent à des coûts de millions pour les mutations, uh-huh. mais lolo aussi bo setlo ay euh, ville de Dakar Saint-Louis parce que nous sommes am moyens motax Nous ni dañ koy yóbbu mais yow it bon loolu rek nga ci am satisfaction boobu nga ci am former xale bi parce que n'ayant pas de moyen aussi nga mun ko bàyyi mu mun a dem mu ne talent moom feneen. waaw mu solo lancer franc pour euh, benn bi raté mais loolu tamit. boo sànq xam nga non de Sénégal a feebar. Sénégal <laughs> ñoo feebar. gis que bépp boo seetee suñu équipe nationale yi. dañuy dem jouer à l'extérieur ou même chez à domicile. équipe adverse yi koo si jox ñaari lancer franc day dugal ñaar yëpp. sénégalais mooy raté ñaar wala benn lay dugal. ci waxtu bobé. donc pourcentage de réussite au lancer franc au Sénégal. waaw boo le la tourner autour de 30 à 33 Alors, pour cent. ah loolu nag na alors que yaa ngi tiré bal arrêté tout est arrêté.

waaw waaw waaw ndam la nag parce que lii c'est une première yàgg nañ fi di organiser ay championnat dans la petite catégorie ay kii mais fête bu mel nii nag wax dëgg yàlla bon ça fait plus de 50 ans maintenant que j'encadre euh, maa ngi ci basket bi euh, lu mel nii moom maa ngi koy door gis macha allah mu nekk euh, lu am solo te lii dañ ko war a pérenniser. ah waaw waaw waaw man loolu dinaa si bég parce que lii daf may fàttali ndeysaan suñu final yi ñu daan de ay coupe du Sénégal final du championnat yi ay final de coupe communauté urbaine comme on l'appelait à l'époque à Dakar. mais di ambiance bi moo daan. coach ay ja ay yan euh, bon moi j'ai joué ici jusqu'en 85 j'ai joué ici jusqu'en 85 dem phase finale montée en première division à Saint-Louis. Malheureusement, avec le Casport, on avait perdu à cette époque-là Saltigué Monu Doroniek. Après, c'est la que je dem Dakar, joué du Djaraf. Def Djaraf Après, j'ai US Goré. US Goré, il jouer joué jusqu'en 93, 94. Je aussi Watt. vous bon. Vous vous un coach États-Unis nga ah waaw lolo mom, du lolo allah loolu euh, bon modestie à part là, modestie à part ah, mais xam nga nak ñun bu ñëk ñun dañ da euh, amuñu won ambition yu boy yi am léegi Té basket bi ça ne paye pas son nom comme actuellement bu ñëk da ngay jouer pour wane ni mën nga pour le alors plaisir. voilà pour le plaisir c'était un loisir alors que actuellement nag c'est c'est un métier c'est un métier. C'est ça la différence. mu nekk lu donc coach Tay, euh, honneur le pour euh, xale yi nga xamante am nañu ñi mel ni pour ngeen gën leen li ngeen amul am ñu am ko te ko ni ba 10 ans. buñ ci amee benn internationale sénégalaise. ki nga xamante ah, ne Ziguinchor la bàyyeekoo. Ah. xam naa Ziguinchor génération am infrastructure sportive. waaw waaw waaw waaw man gëm gëm si génération bi may gis nii muy dem mm. et dans un futur très proche. C'est dans un futur très proche. Hein. parce que déjà dans les petites catégories. malheureusement dernière euh, U19 bi passé non U18 en filles. U18 uh-huh. euh, en filles. Euh, présélectionné woon nañu mais c'est au dernier moment dañu wàññiwaat kooku problème dans les jugements supplétifs loolu temps il faut que nous ñi ñu la tricherie sur les âges là waaw waaw la tricherie sur les âges là moom loolu il faut que ñu bàyyi ko baaxul da yàqal da yàqal joueur euh, Mohamed ñu gis tamit U19 hmm. ci euh, fan yi ñu génn ñu def liggéey bu am solo ci góor ñi mais coach loolu nekkoon na mbekté ci yéen en tant que formateur. waaw waaw waaw bo sété gis nga e euh, 19 bi seen numéro 4 bi pourtant wa Bignona la booy Bignona yi la. waaw mooy bàcc <laughs> voilà. bu mën basket. waaw ak Sané. ak saane booy bu tent noonu. bopp bi mais kon ci xale yooyu xarañ nañ de. mais waaw waaw waaw gis nga nag ah. ñooñu nag ñoom ñoo yore avenir u basket bu Sénégal mais nag lenn rek laa constaté mooy que ni ki gisee équipe boobu tamit. Ah. mooy rek mooy li ma wax sànq rek amatuñu ay nit yu jub loxo. amatuñu ay nit yu jub loxo mais su ma waxee benn anecdote gis nga man à l'époque man je faisais 750 tirs a 3 points tous les matins. mais coach qui coach 50 tirs macha allah coach qui ki à 3 points panier à 2 points mais def mais dafa remonter camp en camp. wala pourquoi panier ba panier. coach action bi doit na waaw xam que euh, par moment quand tu te sens euh, le sens de la responsabilité ça c'est le sens de la responsabilité tu vois que les autres ne suivent pas tu es capable tu, as fait une bonne lecture, sachant que Niki, uh-huh. le basket c'est accéléré, décéléré. Hein.

ngi noonu waa CMT basket club fu mu toll nii waa Lare Diouf ñu ngi leen di mettre pression attention dañ ko sandwich bu ñàkk bal bi perte de balle et donc euh, waa CMT ñoo ngi doxal attention ñàkkaat na bal bi moom il y a, trop de précipitations des deux côtés. Parce que pour moi, Semte allait jouer un basket de, euh, première division. devrait être euh, euh, elle devrait produire un match très posé, très posé, Au moins, ce qui permettrait à cette équipe de Larry Diouf qui a des ambitions d'aller dans les phases finales de monter en première division, Djang Dara jàng dara si ñoom mais loolu nag ñoom ñoo war a teey xam ni ki dafay metti rek xam nga basket nag wute naa football moom ki mën a waaw ku la mën a la mën xëy na nag à force égale ñuy dute mais boo seetee ñaari équipe yi man wax dëgg yàlla man pronostiqué woon naa xam naa ne ni ki day metti rek mais CMT moo gagné. léegi nag man du voir gis une très bonne prestation de de de de Larry Diouf comme ça moom le ko Je jéem ko comparer ak ce qui se faisait dans les phases finales de montée est-ce qu'elle a la possibilité de monter oui ou non. man lecture boobu la ñëw en tout cas fu mu toll fier de la ci Casamance. ay ndaw hmm. bëgg basket lool muy góor di

ndam la ndam la ndam. Mohamed Sagna. waaw waaw ñoo ngi fii ci stadium université ñu ngoog. waaw waaw. waa université. <laughs> ñoom ñooy romb nii. laa ilaha illallah. romb kese gaa di yuuxu mu ngi bu ñuy mbas nu muy mel. maa la wax lii. Mohamed namoon naa stade. ndeysaan. Mohamed damaa namoon stade. des moments historiques. ndeysaan waaw taxawaay bi moom rafet ah, ah. taxawaay bi rafet na de am na ñu joueurs de taille uh-huh. te loolu moom mais coach lii yëpp dafa bokk ci lu lay loo mas ah waaw waaw xam nga yii nii waaw mais gis nga moment yii nii nga romb public bi yuuxu mais dafay galvaniser joueurs waaw ku nekk di parce que da ngay romb naan ni ki eh waaw man sama yaay a si kaw wala sama papa a ngi si kaw wala sama frère a ngi si kaw déjà ñu gis la rek nga bokk si équipe bi war a jouer rek uh-huh. motivation 42 23 ni CMT ñoo 19 euh, points d'écart. Wow, 19 points d'écart c'était aussi euh, presque score changez-vous, euh, changez-vous, changez-vous. différence bi 3 4 points la. Ah. boo voilà 3 4 points donc euh, ça voit ça ça ça voit que ni ki Diouf quand même quelle que soit force CMP ñu ngi parvenir à les contenir ñu ngi. bi am solo Mohamed. loolu moy carton bi CMT gagné na ko. waaw waaye gagné ci poñ. bari bëriwul waaw waaw. donc ça veut dire que waa Lare Diouf ñoo ngi yeewu. ñu ngi yeewu ah. ñu ngi yeewu. baax na am dara bu ñu continuer ni mën nañu am dara. Mané la match bi waaw pour ñu mëna am dara nak waaw lenn mo moo mun a mooy 4 minutes yi des il doit falloir qu'ils se disent que c'est 0 0 la nous avons 0 0 4 minutes de ñu war jouer que si 4 minutes il faut que ma war ko gagner par 6 points d'écart wala 5 points d'écart ah, xam nga déjà dafay di loo xam ne ki dafay wàññi déjà seen mais nag li mel ni lii coach ay lancer franc ñu koy raté waa doy na waar moom laa lay wax rek raté na benn waa gis nga bii sax moom asaaloo la asaaloo waaw waaw wax dëgg yàlla mbëkk mbëkk mbëkk wàcc waaw loolu moom du adresse yu américain moom nee dem ca biir ah, waaw waaw waaw waaw. macha allah non xam nga ne courbe bi la deful. waaw courbe bi la deful. Ah, quand le tir est trop tendu. Souleymane parce que am mathématique am physique. <laughs> waaw courbe bi. <laughs> waaw waaw c'est physique mathématique. waaw macha parce que euh, su jëlee courbe ascendante. waaw. bu agul niveau wu oh hauteur wu trait wu. xale bee mën basket. Euh, euh, xoolal ma lii cerceau ah, ah raté na tu vois c'est panier facile là facile mu raté ko nii voilà c'est c'est aussi aussi quand tu as un complexe de supériorité moi, je indi alors que ce n'est pas normal quel warul un complexe de supériorité ou d'infériorité par rapport à qui que ce soit parce que déjà nous disons une équipe de première division nit di ko nous prestations, prestation les gens se poseront la question à savoir mais nous, nan nous des def mais aussi, coach, il y a une chose qu'il faut comprendre. Mm. C'est vrai que un euh, match mm. du football, tu compétition, mm. le public comme est ce que nous jouons mentalement si joueurs yi fort est ce que impactez le système jeu bon je suis fii fii fini. Ah, parce que nous, ah. mel ni CMT joué neuf, en première division ah. parce que daaw équipe bu sommes basket ñaar ñoo demi-finale, demi mais quest que vous faites niki, stade presque 15 000 places. Hein. Voilà, alors que final, il y a presque c'est à 3 quarts remplis. Donc, nous avons public qui mais aussi jouer terrain public parce que c'est un terrain d'entraînement adapté donc euh, <laughs> ça, pour certains spectateurs, ils saurait nous air de jeu. Mais si on fait qu'on la rue du flot, on peut dire air de jeu à gradin, ça ne fait même pas deux mètres.

waaw jàngat am na ci daal. waaw jàngat am na ci kay mais loolu moom moo lay wan rek ni ki seen benn équipe bu aguerri yi la boo seetee ñoom bu ñu ñëwee dañu am ay structure d' attaque yu ñuy teg jouer pick and grande bi génn ñëw écran wal porteuse de balle bi kooku drive renversel ko donc moom mooy indi ñooñu ñuy nekk tout le temps ci suufu panneau bi donc ñoom ñu ngi organiser wu. mais ben ñee nag ñoom ñoo déssé wat organisé wu tuuti parce que bo cété tam école de basket c'est école de basket la plupart du temps système de jeu ñuy jàngalé faire à cheval la ak yooyu donc ñom su xëy na si loolu la mais xamna ni dinañu grandir fi de quelques jours. petit à petit l'oiseau fait son nid. waay ci waxtu boobee euh, waa CMT ñoom ñoo ngi doxal amna lu xew amel mel ni Lac Franc lay gën a niroo coach Wow, parce que faute d'équipe yi xam basket monde carton bouné, équipe quatre fautes collectives à partir de la cinquième faute nous tirer toutes les fautes seront à tirer. le mooy indi quelquefois nous devons comprendre nit fait faute si sa quand franc qui fait. les gens se posent la question à savoir Nous

panobi bi <laughs> solo parce que yow concentré nga xool ko uh-huh. jël bal bi teg ci suuf mais soo ko bëggee yëkkati day jaar daal sa kaw bopp donc da fay obstruire une fraction de seconde coach yow xalé war nañ la jege bu baax a baax non coach kii moy coach Hall c'est le formateur des formateurs waaw parce que aussi bo seetee entraîneur yi nek fi mais c'était mes, mes jours. <laughs> c'était mes joueurs. C'était mes joueurs que j'ai eu en, en, petite catégorie. Ah, ben, ben, encadré les coach. Maintenant, euh, c'est des collègues, hein? c'est des collègues avec connaissance. Nul ne détient le monopole du savoir. Question de volonté, avec abnégation. Voilà, lol. Vous solo. franc, manqué côté. Euh, CMT. CMT a di attaqué la Diouf bañ nañu. waaw gis nga léegi Lari Diouf fii def euh, une très bonne défense. Il a fait def prise à deux. waaw bu bal bi dem. voilà zone presse le loolu. zone presse mais malheureusement dañ ko dul maintenir. parce que c'est des défenses Qui xam ni ñoom koy fractionner alors que ça ne devrait pas être le cas. attention si tu t'engages. oh Erdat Erdat waay. elle a manqué le panier attention. Valérie rue du Doral, noonu di numéro 11 du jox partenaire Bon, attention elle va essayer de percer Il loolu mu ngi pour solution attention. la défense est très agressive très agressive Tu profondeur bi. très agressive elle chute elle rate elle rate attention Panier facile, panier facile. Ah, c'est des paniers qu'il faut concrétiser. Coach. Non, mais justement, elle n'a pas. Parce que nous, si nous le ballon, nous allons attaquer. yow déjà am na nit bu fa ne soo ñëwee taxaw mii mi au moins le mu dee dee nga le faute deux points plus la faute waaw au lieu ngay am ay deux lancers francs yo xamni ki dang len di raté nga taxawoon fofu jël fofu faute panier moo gënoon. bu nekk lu am solo kon si daanaka xam-xam bi nekk sa bopp macha allah xale war nañ la jege. <laughs> waaw non mais on est ensemble ñu mag ñoon on est ensemble. on est xam nga mais xam nga à un moment donné période de compétition ku nekk ya ngay toog sa club liggéey mais n'empêche nous sommes un collège de techniciens et nous travaillons wax dëgg yàlla sumay boy booy lañu te dañuy di jël ci conseil wax dëgg yàlla on partage beaucoup. on partage nous sommes à 27 secondes de la fin de ce carton. waaw waaw ñu gis ni am na ñu laaj temps mort. waaw gis nga gis nga li ma la doon wax rek CMT ba léegi. <laughs> moom mooy dominer carton bi gis nga c'est léegi c'est 20 points d'écart c'est 20 points d'écart c'est que indiwuma feuille statistique te jegewuñu aussi table bi mais sinon mettez un carte en bu ne dinañ la wax ni 2-1 la deuxième carte en 5-4 troisième carte en lii ak là. xam nga bon comme niñ ma jëlee au dépourvu looloo moo tax munu a jox euh, les statistiques euh, réelles am na solo baax na baax na waa CMT ñoo ngi am lancé franc ñu ngi waaj waa CMT ñu ngi waaj arbitre baa ngi noonu di ko waaj a jox bal bi soxna saa ngi noonu soxna saa ngi noonu elle rate Man na panier bi c'est des points qu'il faut c'est des points qu'il faut récupérer Serge Bango oh. anormal anormal c'est des choses man yo xamni wax deug yalla man entraîneur là, mais man me concevoir ñu jox la ballon lancer franc nga sànni bal bi du lal dara. ñaar yëpp la raté. Eh non manque de concentration. Larry Diouf a ngi doxal. coach Hall loolu c' est c' tiré sans conviction. c' tiré coach Hall lii xale bu jigéen bi def merlo na ko. li dalay da lay lenn rek li du luy neex coach. waaw pour une joueuse de première division c'est anormal. c'est anormal. absolument.

Moi tu as ñuy am difficulté mais ce qu'on a verroué, parce que le pourcentage de réussite au tir est trop trop trop trop trop faible trop trop faible donc euh, tu donnes la possibilité à l'adversaire de prendre le ballon et de pouvoir s'attaquer. On est lu am solo. les officiels. Nous avons le maire de Bignona le maire de Dignaki, nous avons le maire de la ville de Ziguinchor Abdoulaye Baldé délégation Moutchakou. ah vraiment Abdoulaye Baldé Nagman. je lui tire chapeau je lui tire chapeau pour cette fois-ci hein. parce que mu depuis 2009 depuis 2009 mu mais lu mel nii mu koy door def. c'est vrai que dafa accompagne le football bi. waaw waaw amoon na fi ay football mais waaw bi c'est la première fois c'est la première fois c'est la première fois parce que les équipes de Ziguinchor yàgg nañu sollicité la municipalité hein mais malheureusement doo am bien suivi dañ day promettre promettre promettre rien que des promesses mais cette fois-ci vraiment il a tenu à sa promesse mais ne bañu ñu amaat yeneen ay yenen infrastructure waaw wax na ko wax ni ñongi wacc ay projet yu am solo waaw di jëm ci walum infrastructure sportive pour ndaw yi mën a wane euh, talent man man sen talent ci euh, discipline yu bari nee lu tollu ci euh, juroom ñett infrastructure de proximité macha allah maanaam ay kër yu ñuy tàggat ay ndaw te ñu joggé lolaskam mu nekk lu am solo waaw xam nga rek entre euh, un projet et la réalisation du projet il y a la mer à boire. <laughs> waaw waaw waaw su fekkoon ni que c'est une réalisation à court terme C'est ce que dinañ ci bëgg. coach dafa mel ni dugg nañ ci quatrième carton. le dernier. voilà ah. on a joué euh, quelques secondes de ce carton On a un carton décisif maintenant pour les deux formations. Finak, le savons que nous devons prendre l'âme et que il faut à SMT imposer cette suprématie. Il faut voir la Rue aussi nous battre, pour voir cette bonne bonne xëy na euh, ñu réduire score wala soit wa coach ma laaj la benn affaire. Ah. parce que est-ce que day am égalité. l'international non non non euh, basket amul égalité. basket mom Coupe Ballon d'Or africain El Hadj Diouf. Ah, dugg si eh, ah, waaw El Hadj Ousseynou Diouf dugg si l'international sénégalais. El Hadj El Hadj Diouf. double Ballon d'Or africain mu ngi ala daw me bu yëngaloon Séoul. machallah allah yëngaloon Corée. ndeysaan sama xel day dem fii ci dem si yàlla Jules François Bocandé. ndeysaan yàlla yalla ko yàlla yërëm. sama xel day dem ci.

ndaanaan la. ah mais CMT prend le large nak CMT prend le large. Lari Diouf ñom duñu waron waroon def moy jéem réduire le score. bo seetee CMT yéegewaat na CMT yéegewaat na parce que tam yéeg na niveau bi niveau bi yéegaat na de. aywa. ah waay waay waay waay waay. fu mu toll nii CMT ngi wéyal. 54 28 kii di Diouf it mu ngi ci mbir mi. Ansoumana Da Silva. koo bëgg mu ñëw ci plateau bi dana fi ñëw Ansoumana Da Silva koo bëgg mu ñëw ci plateau bi dana fi ñëw indil ñu Elaar Diouf

GMS sur le plateau de GMS le double ballon d'or El Hadj Ousseynou Diouf fan si yaa ngi noonu fan si yaa ngi noonu di daanu leer fan si yaa ngi daanu leer El Hadj Ousseynou Diouf. lay dalal fan si yaa leer El Hadj Ousseynou Diouf. gaynde ñu ngi dalal kenn du di la nuyu. te di rafetlu sa teewlu fii ci euh, fii ci Casamance. El Hadj Casamance doon na bërëb boo xamante ni bi ngeen di préparé mondial 2002 bokkoon na ci ay dëkk yi ngeen jaaroon tey yow nga ñëwaat fii lan nga séq ak Ziguinchor. Euh, damay nuyu euh, waa Casamance yëpp. waaw di ni fii bu ma fiy jaar damay euh, kontaan saa su ndax mën naa wax ne tey jii euh, nit ki ma gën a defar sama adduna dans ma vie dans ma vie euh, footballistique et sportif, c'est Jules François Bocandé moom laa bëggoon nuru moom mu wan ma yoon bi et je crois que aujourd'hui euh, su ma wanee yoon bi Sadio Mané rek ça veut dire que ni te mu bokk ci région Casamance sorewul fii donc ça montre que ni rek Jules nañu Jules nañu delloo li mu doon di wax ni ñëw fii nag lu may neex la mais ñëw si stade bi daf may triste. parce que jaar ci armel yi jaar ci armel yi ñëw ba fii euh, lu may luy tooy sama xol la ndax gis ki nga xam ne moom laa gënoon bëgg si monde football. waaw mu nekk sama papa tamit romb ko mu tëdd te mënulul boppam dara. luy tooy sama xol la. di wax rek ni. ndeysaan euh, damay remercier aussi. Euh, le maire Abdoulaye Balde mi nga xamni tay di bi mu yëgoon ni ngi fi. Mhm. Euh, démb ñoo and dem ziare ji euh, suma grand Jules. macha allah démb ñoo nek toute la journée mu ni ma basket dafay am fii tey jii. Mhm. la jeunesse sera là ma ñëw fi tamit maniko dina ko ma ñëw. maa ngi nii conk conk esi conk esi laa jóge nii mhm. joxe coup d'envoi ni lu mu gudd gudd gudd dina ñëw te def nako ko Casamance nag moom at man dafa am lu bëri lu ñu bokk. mooy boo gisee doomu Casamance day am jom day am fulla day am fayda et je crois que ni loolu Jules moom ko inculqué ci football mm-hmm. moo ni ma il suffit pas d'être le meilleur mais il suffit euh, d'être le plus tranchant loolu la ma daan wax. Mm-hmm. et je crois que Casamance moom du ma def lu dul euh, di leen gërëm ndax dañu bokk ci man et d'autant plus que nag di leen wax ni sama première maam sama première maam sama maamaati maam fii la jógee.

Ça montre que le maire a fait du très bon boulot. Ça montre qu'il y a des gens derrière. Et bientôt, avec l'élection il y a li mu leen di wax rek man Ablaye Ablaye suma suma kharid la avant tout man moom dañu yàgg. et Ablaye qui ko xam xam ni xamul caaxaan parce que avant tout vous xamee liggéeyam xam ni c'est un c'est un policier de base. c'est un commissaire de base. c'est quelqu'un euh, qu'on tue mais qu'on ne déshonore pas. donc c'est quelqu'un qui mérite qu'on soit derrière et c'est quelqu'un mu nga xam euh, man xam

El euh, bo fi ñëwee luñ la bàyyee ni nga dem te waxtaanuñu ak yow ci lu jëm ci équipe nationale du Sénégal El bu ñu dégloo ñëpp ñuy analyser équipe bi dañu naan jege na li ñu déssé desee bëreetu légui ñu laal pot bi di Coupe d'Afrique nonu nga ko gissé yow it xam nga football dafa doy war euh dama bëgg nak les joueurs l'entraîneur et même les supporters se remettre en question parce que équipe bu dem finale pour delluwaat finale fay jafay vous voyez France qui a fait une finale de Coupe du Monde. Vous voyez la Coupe de Robin qui est venue. Et tout le monde attend en finale. Donc pour dire que le football le sport, il faut se remettre en question. Entraîneur en première parce que c'est lui qui a pris les joueurs. Il a 24 joueurs. Ou 26 jours ou 25 jours. Vous les 25 jours, vous avez 11 jours, vous un remplaçant. Il ne faut pas qu'on se loupe parce que la Coupe d'Afrique dit coupe d'Afrique bu important lay nek, bu am bu am importance lay nek ci ñun parce que euh, jour yu bëri peut-être que ñoo ngi dem sen trentaine sen trentenaire nan ko bàyyi xel bàyyi xel tamit ni euh, entraîneur bi il faut qu'il gagne aussi parce que nit bu bëggé avancer il faut que ñu waxante deug ndax fi ñu tollu ni mhm. Sénégal amat lu nu lu nu def lu dul gagner wuñu coupe d'Afrique bi di ñëw. defuñu dara dara on a tous échoué. Mhm. et je crois que on doit le mettre dans la tête des supporters on doit le mettre dans la tête des joueurs on doit le mettre dans la tête de l'entraîneur et l'eau momo am solo parce que d'abord, dañ bunu ñu demee ba bee passé dañ ni ko won mu dem ba final peut-être que buñ ko waxone ni que demal nga jëli ko dellu si ñu dem jëli ko parce que gagner tamit gëm-gëm la gagner euh, c'est une c'est une organisation gëm-gëm la et je crois que euh, yéen it am ngeen ci part de responsabilité il faut dire les choses comme ils sont modi di lu ñu def lu dem gagner wu Coupe d'Afrique bi au Cameroun defuñu dara et d'autant plus que la gagner au Cameroun daf ñuy fajal lu bëree loolu dana la neex waaw dina ma neex dina neex Sénégalais ndax je crois que Sénégalais yëpp doon xaar si Coupe d'Afrique bi Sénégal woon wara gën waroon njëkk a gagné c'était au Mali contre le Cameroun où on a pas démérité on a fait un match pas égal on était meilleur que les Camerounais mais le bon Dieu allait vous dire. ci Mali bu may fàttali raté woon nga euh, ci tiro bi raté on nga sa penalty mu nekkoon man man man suma raté Sénégalais war nañ mako ko mën bàyyi. ndax ku leen yobbu ba fofu si dooleem Sénégal dugal 14 14 bi si 14 bi yi ma dugal 9. Il y a war nañu ko baal te baal nañu ma ko. mais comme limay wax rek. il euh, y a que les meilleurs qui rap mais nak c'est pas une façon de dire aux enfants qu'il faut rater. mais il faut les marquer les pénalties il faut les marquer et les finales il faut les gagner. deux finales perdues maintenant le troisième on le pardonnera pas. am ben tam ben bon euh, bu bëggoon ñu waxtaan ci walum euh, infrastructure sportive yi rek Sadio Mané waxoon na état pelouse Lat Dior créé un bruit yow li nga xamante ne yàlla def na ni dem ba toj nga Bolton toj nga Liverpool ñu gis ni fii si euh, Sénégal nekk na équipe yi nga xamante ne c'est la première nation africaine mais am nañu jafe-jafe ci wàllu infrastructure sportive lan nga am j'ai pas dit que mon petit frère Sadio Mané li mu wax Sadio leader la lu mu wax daf ko war a xoolaat comme El Hadj Diouf li muy wax daf ko war a xoolaat euh, yaakaar naa ni état bi dina li Sadio Mané wax dinañ si bàyyi xel mais bo nekkee leader wala booy jouer ci Afrique li may wax suma suma suma xarit yëpp ak si ñi bëgg ñëw en Afrique il faut s'adapter parce que ñun bi jouer di qualifier coupe du monde mais Maroc moo ngi gënoon baax stade Égypte mo ngi gënoon baax stade mais pour nous qualifier loolu lépp abstraction yooyu yëpp dañ ko war a jël def ko de côté euh, mon petit frère mes petits frères je vous le dis Afrique dafa am ay réalité La réalité de l'Afrique, da ngay def abstraction def abstraction les supporters les supporters sont très exigeants la balle dara. donc li wax euh, les joueurs de l'équipe nationale mais nous bu ñu ko ni li ñu am wax ni ñun ko du monde parce que tey jii nga dem di football état bi loko waxal tamit d'accord na ñu waxal ni amna ay manquement mais buñu ñu ni état bi tamit jox la avion mu yobul ba Congo avion bi taxaw di la xaar xam nga ñaata la Sénégal perte si milliard si si avion bi taxaw di xaar 4 jours voire 5 jours une équipe nationale. donc état bi ba paré hôtel yi gars di dugg. c'est des hôtels 5 étoiles c'est que vous ne pouvez manqué de nous wax na min parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui le rôle Bob la mon rôle aujourd'hui c'est de fédérer mon rôle avant c'était de crier aujourd'hui moi mon rôle c'est de fédérer et de montrer à tous les Sénégalais qu'on doit être ensemble la main dans la main et c'est comme ça qu'on va gagner la Coupe d'Afrique Nous ne groupe média du sud amnañu radio amnañu site internet ñoo ngi ci bépp plateforme digitale di émettre lenn lañu bëgg mooy licence télé xanaa hélas boo ci waxee ñu dégg ñu. loolu dama koy wax si kanamu télé et maa ngi ñaan le président de la république mi nga xam ne tey jii euh, c'est le premier sénégalais defal leen ko waa média du sud ndax aujourd'hui euh, mérité nañ ko et je crois que samit buñ ko amee day tax problème yu bëri yu ñuy dégg entre Casam si euh, Casamance nit ñi wax Casamance ay Sénégal bëgg bëgg wax leneen day tax euh, euh, euh, discours aussi ngir di gën discours entre région aujourd'hui dama Sénégal tey jii amul passeport casacé amul passeport saint lucien amul wa cas tey jii li ngeen soxlo ni man ma ñaan le président de la république ci son excellence mu dimbali leen defal leen ko rataxal leen ko ba ngeen am ko pour euh, information yi di gën yomb. jërëjëf El Hadj djouf man bala ngay dem dama lay sante di la gërëm. ma ngi dëkk Cité Niax fa laa màggee fa bac dang ma daan dawloo Cité Niax ba Ndiolofène. dëgg la sa yaay di ñu defal teranga. merci beaucoup bëggoon ñu lol merci sa yu Sénégal gagné rek ñun ñëppay kontaan. lolay Sénégal da nga def mbég et encore bon courage à vous aussi parce que métier bi euh, c'est pas trop facile parce que information mais le plus important c'est que vous faites il faut que les gens sachent que vous faites un métier très noble tous les journalistes parce que football ngay ngay dirigeant wala nekk di c'est vrai que le sport est magnifique, mais il ne faut pas oublier les organisateurs. Les organisateurs, en tout cas, on vous remercie et espérons que la Coupe d'Afrique qui va, qui va venir, nous nous beaucoup de beaucoup travailler la main dans la main et, essayer d'aller le gagner. Je, ne sais pas c'est quoi le planning de, de sur son agenda, mais si vous êtes libre demain, on vous invite à la GMS, on fait un plateau ensemble. Mais c'est sûr que je vous dirai la vérité tout de suite. Demain, je rentre vers midi, Inch'Allah. Mais par contre, je vais revenir souvent ici. Je vais revenir souvent et même, je vous donnerai mon numéro personnel. Quand vous aurez besoin de moi, et de toute façon, les gens Dakar, New York, France, on peut toujours travailler parce qu'avec les SMS et travailler aussi avec les téléphones et travailler en vidéoconférence, c'est possible et on le fera ensemble. Merci beaucoup. Merci que le bon Dieu vous garde. Merci Merci et vive le Sénégal. Merci. Merci.

village Ousseynou Diouf international euh, sénégalais voilà ñu ngi wëyal ci waxtu bobé, 61 39 61 pour euh, Wa CMT basket club et 39 pour Wa euh, La Diouf voilà c'était donc li nga xamante Et lu am solo El l'international sénégalais voilà jërëjëf. pour ta disponibilité jërëjëf pour ta disponibilité El Hadj Ousseynou Diouf international star ngi noonu wallahi star ngi noonu di daanu leer lii moom ndeysaan nekk na li nga xamante ne euh, neexul am euh, ñu ngi koy gërëm pour sa disponibilité 62 39 à l' instant nous poursuivons ce direct ici au stade Iba Mar pour euh, vous faire vivre justement cette euh, finale voilà mu nekk euh, li nga xamante lu am solo absolument ci dit la Diouf ak waa basket club nest na li nga xamante ne lu am solo ñu sur le plateau Alaw Dawme coach la nga xamantene il a fait euh, les beaux jours euh, du football euh, sénégalais. absolument absolument. le soir si waat plateau bi ganaw bu ñu dalaloon euh, El Hadj Ousseynou ñu doon waxtan lu yatu ci li jëm ci walu tagat yaram. Ah. match baa ngi woy te gis ngeen ñu wa CMT ñoo ngi gën di creuser écart bi. waaw parce que boo seetee actuellement nii ils sont à 22 points d'écart 22 points d'écart mais boo seetee tam ba léegi. c'est au premier carton le écart bi gënoon a kii. waaw waaw écart bi ah fa la ëppee woon quoi mais léegi ça tourne autour de 6. 7 euh, points d'écart par, par, 62 40 plus de 20 points d'écart 22 points d'écart même docteur euh, euh, qui dit euh, coach Hall Mirmi mi à 1 minute 40 secondes moom ni euh, Diouf il faut que nous réorganisions quoi parce que nous avons un problème euh, au niveau des attaques là au niveau de la défense elles parviennent à défendre su en homme à homme mais c'est un homme à homme il faut que quelquefois parce que les gens qui a sonnal ils sont écart parce que nous seetee presque tout le temps dañu jël équipe l'équipe en défense homme à homme c'est au premier quart-temps et où à un moment donné une défense 1-2-2 bon c'était bien hein, mais fenn rek lañ flancher c'était au niveau de la troisième ligne donc avant nous doon changer défense il suffisait que l'entraîneur bi euh, régler situation au troisième ligne direct et maintenir cette défense là Nous nous permettre de nous reposer wu tuuti comme ça si nous rebond rebondir, nous devons explosif mais malheureusement, ils ont couru tout le temps. Face à une équipe Joli très panier, Oui, oui, pas mal, pas mal. Pas mal. Voilà, nous sommes du voilà le Juve.

moo nekk di yëngal tribune bi. wallaahi bu ala doome ngeen di am deuxième période bi. waaw match bu war a neex mu nekk lu am solo. Mohamed match bi nar na torop te dagal naa ni sax fii fu ñu toog nii. Uh-huh. université bu ñu dugalee. Hmm. xam naa ñii du ñu ñu dëkk parce que yuuxu yi moom. dina tar torop. ah waaw non dañu war a yuuxu sax. parce que say say say say ñu taxal plateau bi. ah xam naa loolu lay gën a niróo. Eh, non plateau bi du toxu du toxu du toxu. Merci de nous prêter attention. Merci de rester euh, connectés sur les plateformes du groupe Média du Sud. Facebook, groupe Média du Sud l'officiel, sur YouTube également. Vous nous écoutez sur la 89.3 ici à Ziguinchor. Nous sommes au stade Alim Sud-Ouediata pour euh, cette finale, la première édition de la Coupe du Maire. Larry Diouf qui est en train de perdre ce match face au CMT. Les filles vont certainement remporter cette coupe en attendant la finale chez les garçons entre l'Université Sansec de Ziguinchor et toujours la d'une Une belle formation qui est en train de faire du bon travail pour euh, donc, euh, la formation de la petite catégorie. Ah, c'est la crème actuelle du basketball de la région. mais dans la toute petite catégorie quand même, je vois que Niki aussi à Giguinchor, les gens font un très bon travail chez les minimes et autres là, euh, ils font du bon travail. il ne reste que 38 euh, secondes. 37 36 36 voilà 32 20 secondes 29 euh, voilà on arrêt. y' a faute y' y' a se passe une faute. une faute faute

C'est là qu'ils ont, c'est là qu'ils ont euh, nous perfectionné leur jeu sans ballon. Madame Bokande, il était toujours disponible par rapport au portrait du ballon. Wow. Am timing bi nga xamné dès que suñu centré rek il va mettre la tête parce qu'il avait un, bon départ. 3 secondes, 2 secondes, c'est fini. Le tir. C'est fini. Eh ouais. C'est eh, fini. C'est fini. Eh, CMT Basket Club. Basket Club. Sacré champion de la première édition. de la première édition de la Coupe du Maire. Mohamed c'est une belle victoire. Une très belle victoire pour cette formation du CMT. Ah oui, oui, oui. Ça, il faut Il faut, il n'y a pas photo, a pas photo entre les deux équipes. Mais l'équipe de Larry est une équipe à encourager quand même. Absolument. Ah, c'est une équipe parce que sortir et dire que ce sont ces deux équipes-là, c'est des équipes qui, euh, sont nées d'une école de basket. Hein. C'est une école de basket. Des choses qui ont appris à jouer ensemble depuis la toute petite catégorie, qui ont grandi et qui aujourd'hui font la crème euh, du basketball euh, de la région. Ça montre qu'il y a du talent dans le sud du pays. Ah oui. Il faut vraiment accompagner ces jeunes, ces jeunes plutôt pour pouvoir euh, tranquillement avoir euh, dans les années à venir euh, une belle pépinière. Waouh, les règles nous sont soxla moyens accompagnement. accompagnement accompagnement. parce que khaleifi yi fii volonté. l'entraînerie a une volonté. mais quand les moyens ne suivent pas tamit voilà on va essayer de voir d'avoir les coachs. d'avoir les coachs sur ce plateau. on va essayer d'avoir les coachs sur ce plateau plateau. Le coach, ah, le coach de CMT, le coach Blaise Biaille, qui est champion donc, de cette première édition. Le coach de CMT Biaille. La première édition de la Coupe du Maire de voilà. Amna retour. Hein. coach de CMT Basket Club. Basket Club. Le coach de CMT Basket Club qui nous a rejoint sur ce plateau. Ouais. Euh, monsieur Biaï, 14 ans, 14 ans Machallah. macha allah monsieur Biaye yow yaay coach su CMT basket club ñu gis ni tey am nga ndam ci kanam Larry Diouf lan moo nekkoon si secret. comme niñ ko xamee rek affaire bi mbir mi liggéey la te ñun ça fait plaisir mooy de partager et d'échanger avec les équipes yoo xam ne fekk nañ ko fii à Ziguinchor mbett la si ñun parce que comme niñ ko xamee coupe du maire nuñ kon nuñ ko organiser ba ñun ñi koy joué nii. Euh, plaisir la ñun ñu qualifier final te am si ndam yalla may ñu ndam quoi boobu mom euh, gàcce nga ma équipe bi ñu ne euh, à Lari Diouf parce que ñun ñëpp sommes bi la on lutte pour le même objectif Moi, promouvoir basket zone sud bi té di féliciter encore coach bi di encourager ses joueurs di remercier de passage waa GMS ak képp ko xamné ne teewul na fii di les remercier tam

dinañ ci avancement et j'espère que la sera belle aujourd'hui. oui. Euh, dañuy je ma fa non. Ah, ba suba. ba suba ba suba di di coach euh, CMT. basket club. ñoom ñoo daal euh, gagner gagné nga première édition bu donc finale coupe. maire bu Ziguinchor Modou Biaye Ansoumana Da Silva bu fekkente ni mu ngi ñuy dégg ñu ngi koy woo ci plateau bi moom Ansoumana Da Silva. waaw Mohamed Sagna Larry Diouf xëy na buñ ko mënoon am. bu ñu mënoon am coach Larry Diouf. dinañu gënal trop ñu mën a équilibré. absolument en ñoo ngi xool lu ñuy lijjantee coach Larry Diouf waaye ci waxtu boobee. équipe université Assane Seck bu Ziguinchor ñoo ngi tàngalu. pour euh, waajal li nga xamantene la finale euh, masculine ci diggante Assane Seck bu Ziguinchor ak Lari Diouf Lari Diouf nag ñu gis ni ñaari équipe la yóbbu ci finale jigéen ñi ak ñu góor ñi mu nekk euh, li nga xamantene lu am solo la. absolument voilà. ñoo nak di ki di Tamayo. Sister Tamayo. Sister Tamayo. voilà la reine du sud la lion du sud. prestation am la am noonu. waaw Sister Tamayo ñu ngi koy FM euh, 89.3 Système Tamayo wartayri n'ingujal, dial Système Mayo. nane wartayri Thank you. ñu bëgg ñi di la bëgg ñi di la toppatoo mel ni suñu yaay moom la ñu bëgg Balde yow la ñu waxal yow la bëgg ñi di la bëgg ñi di la toppatoo mel ni suñu yaay yow la ñu bëgg waxal yow la ñu ñi di la bëgg ñi di la toppatoo mel suñu yaay yow la ñu bale yow la ñu ñi di la bëgg ñi suñu yaay moom la ñu

fo bu fo bonsoir ayo yaa ñu ne ju fo bonsoir ju fo bonsoir ayo yaa ñu ne ju fo ju fo ju fo bonsoir ayo yaa ñu ne bonsoir. Ay, oigan una. Merci beaucoup, Maman Yafari. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Du silence cathédrale, s'il vous plaît. Nous aimerions encore un silence cathédrale, s'il vous plaît. votre place, s'il vous plaît. Les équipes. S'il vous plaît, un peu de silence. Bonsoir. Rôle bi nga doon joué sànq. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui ah, à une grande fête du sport en général et du basket en particulier. Je souhaiterais commencer euh, la présentation de cette forte et respectueuse délégation du député le président de l'Université, M. Abdoulaye Baldé, sans s'il vous plaît. Hein. Je procéder à la présentation de cette forte délégation sans pourtant souligner un geste. Un geste que M. Eladoux a fait. Dès qu'il a rangé ses bagages, il a fait un geste qui me va droit au cœur. ce qu'il a fait, c'est énorme. Aussitôt, arrivé à Julian il est allé rendre visite

Bourgoul Barandor. Vous avez, vous avez su démystifier l'équipe française. merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, hein, c'est une grande fête. Je le disais tantôt. Cette fête est l'œuvre d'un grand homme, d'un grand monsieur, le député maire, M. Abdoulaye Baldo, le président de l'UCS. Et je dis toujours, un grand homme doit être toujours suivi d'une forte délégation. Aujourd'hui, il est accompagné de la crème, de la crème, de la crème de la Casamance. La délégation est composée de l'adjoint au maire, M. Taïbou de, de, Mam Ali Sidi, adjoint au maire, de Jaina Bamane, adjoint au maire, de Seyna Moussado, adjoint au maire, de Khalifa Bassem, maire de Enampor, de Awadjo, votre conseillère, Bamal maire adjoint à Konda, Adjaratou Traoré, conseiller municipal. Amadou Badi, Diziko, conseiller municipal, Doudou Djei, conseiller municipal, Ibrahim Mbendi, le directeur général de DAPSA au ministère de l'Agriculture. Encore, cette délégation est composée de Moustapha Lodjata, le directeur du Crous, de Suleiman Sonko, le CSA du Kourous le maire de Bignona, M. Momodou Lamine Keita est ici présent parmi nous. Le maire de Dinaku je le disais de plus plutôt, Moustapha Lo il est le maire de Dinaki et le directeur du Kourous Merci M. Diata pour votre présence. Il y a aussi euh, la présence de Monsieur Oman Ning, président de la ZUC Monsieur Ousmane Mané, président du CMT Basket Club, et monsieur Arnaud Ndiaye, président de la Basket, Basket Club. Il y a aussi la présence de Sister Tama, Tamayo. Nous vous disons bonsoir, bonne fête. Il y a, sans oublier, la présence, celui qui représente la Fédération du basketball sénégalais, monsieur Sek. Merci monsieur pour votre présence. Après cela, on doit procéder à la présentation des différentes équipes. Oui, euh, bon, juste, euh, on vient de me signaler que Madame Baldé est là. Elle est présente parmi nous. Merci Madame Baldé. Bonsoir, bonne fête. On va procéder à la présentation des différentes équipes. Je commence par la ZUC. tu magailles. votre attention s'il vous plaît. Que tu magailles tu m'agailles. On commence. D'abord, on présente l'équipe d'Azuka, S'il vous plaît, tu m'agailles. Votre attention, s'il vous plaît. Sans oublier le sponsor officiel de la Ligue régionale de basket de Ziguinchor, la Casa 16. Sans oublier les différents organes de presse ici présents. Le groupe, le groupe GMS, il y a la FM, Sud FM, la Génération FM, Sans oublier aussi les différents techniciens du basketball, les anciens du basket, les vétérans, ils sont là. Grand Alain bégué bëggee naa leen bu baax a baax jaajëf. D'accord, ah, je, je présente d'abord ah, l'équipe de Larry Diouf. Larry Diouf, le numéro, le numéro 4, Anjaye. Le numéro 4, Anjaye. Ah, il y a le numéro 5 J Prera il y a le numéro 6 M il y a le numéro 7 A Andrade Il y a le numéro 8, Achoub. Il y a le numéro 9, Eutendin. Il y a le numéro 10, Ijata. Il y a le numéro 11, MBI. Il y a le numéro 12, Pessagnan. Il y a le numéro 13, Badi Il y a le numéro 14, Injay. Il y a le numéro 15, Adjouf. Les arbitres officiels de ce soir sont D'abord, on passe par... Euh, s'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, mettez-vous là. S'il vous plaît, mettez-vous là. S'il vous plaît, mettez-vous là. Bon. Azik, d'abord, euh, les arbitres. Allô Les arbitres officiels de ce soir. Euh, Lamine Sissé. Tidjan Diallo. Moussa Mankadjan. Azik, Azik, votre attention s'il vous plaît. Monsieur Magay, Monsieur Magay Gay, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Capi. Laridjouf, Capi, capitaine Laridjouf. Monsieur le capitaine, s'il vous plaît, faites face à la tribune. Faites face à la tribune. Zika, Il y a Adjaou. Adjaou. Il y a le numéro 5, Monsieur M.L. Ndiaye. Il y a le numéro 6, Monsieur M. Sambou. Il y a le numéro 7, Monsieur S. Sek. Il y a le numéro 8, Monsieur M. Sow. Il y a le numéro 9, Monsieur M. Fall. Il y a le numéro 10, Monsieur Seka Sambou. Il y a le numéro 11, Monsieur P.D. Joku. Il y a le numéro 12, Monsieur Kebene. Il y a le numéro 13, Monsieur P. Gay. Il y a le numéro 14, Monsieur Ade Jaro. Et le numéro 15, Monsieur Ofal. Le coach Magaï Gay, l'adjoint Charles Bassène et le médical Roukina Diouf. Venez s'il vous plaît là, venez vous mettre là, Azuk. Le soft, Azuk, Azuk là, Azuk, là, là le staff technique, Monsieur Arnaud Ndiaye. Monsieur Arnaud Ndiaye. Monsieur Arnaud Ndiaye, on vous demande ici. S'il vous plaît. vous plaît, hein. s'il vous plaît. Voilà donc euh, retour ici au stadium Alim et Diata de Ziguinchor. Mesdames et messieurs, chers euh, auditeurs de la 89.3, mais également les internautes, vous qui nous suivez depuis le début euh, de cette finale ici au stade Alim et Diata. au départ, nous avons donc suivi la rencontre Mohamed Sagnan, la rencontre qui opposait CMT hein. et Larry Diouf en catégorie euh, des filles, euh, mais également euh, cette belle affiche qui va donc dans un moment à l'autre se démarrer ici au stadium Aline et Diata Ziguinchor. En première partie, vous avez donc suivi Suleiman Diallo, clin d'œil à lui également, à tous ceux qui concordent cette réalisation pour faire vivre cette grande finale qui porte donc sous le haut marénage de monsieur donc, le maire de Ziguinchor qui est donc le de introduire justement euh, le reportage signé Fatou Djokou qui donc... Voilà. La première rangée des officiels de venir faire la présentation. Voilà donc... Euh, nous allons donc suivre le coup d'envoi officiel coup d'envoi officiel donc sera donc mené justement par le parrain, le parrain de monsieur Abdoulaye Baldé, l'honorable député le maire de Ziguinchor, accompagné d'une forte délégation qui vont donc euh, donner le coup d'envoi officiel de cette euh, finale finale qui concerne les garçons. Je rappelle, nous aurons Larry Douf qui va donc s'opposer à cette équipe de la suite de l'Université à Sansec des Iguinchon. Mohamed Sagna, une belle affiche en attendant le coup d'envoi officiel. Justement, vous l'avez dit, une belle affiche, euh, il faut le dire. En plus, cette équipe de l'Université à des Iguinchon, c'est une équipe a fini de montrer euh, ses talents ici au niveau de euh, Ziguinchor. Cette équipe aussi qui va croiser euh, le fer parce que la Reduc aussi, ce n'est pas une petite équipe, c'est vrai. c'est une équipe aussi qui a montré de belles performances. C'est pourquoi ils sont arrivés en finale. Et je pense que ce sont les meilleurs qui arrivent à ce stade. Je pense que ce sera une très belle affiche. Et je pense que l'intensité ou bien même le niveau sera encore plus élevé par rapport à celui qu'on a construit constaté euh, dans la rencontre euh, des filles. Tout à fait, Mohamed Sagna. Euh, en attendant, monsieur le président, Mohamed Sagna l'a dit, c'est une belle affiche des équipes qui sont en D2, CMT, sinon ASUC de l'Université Sec de Ziguinchor, l'équipe de basketball de l'Université Sec de Ziguinchor, mais également Larry Djouf de Ziguinchor, une équipe qui, en termes de performance, fait de grands bons en avant. Vous confirmez cela certainement Oui, parce que ce match-là, il faut le mettre dans un contexte spécial. Donc ça sera un match de revanche pour la ou bien un match de confirmation pour Larry Parce que dans le championnat, c'est Larry qui a eu à coiffer de justesse cette belle équipe de l'université par 62 à 58. Un match très serré, très épique. Donc finalement, donc j'espère aujourd'hui, l'histoire nous donnera raison. Soit c'est la confirmation de Larry ou bien c'est la revanche de l'Azur parce que les universités ne vont pas devoir accepter à ce qu'ils copent encore une deuxième défaite face à cette redoutable équipe de la de la qui est une machine de guerre qui tourne avec minimum avec 80 points euh, par, par, match. Absolument, absolument, monsieur Yahya Ndiaye, l'incontournable Yahya Ndiaye, un doyen qu'on ne présente plus ici en termes de sport. À l'instant, on assiste Mohamed Sagnan à la présentation des joueurs des deux équipes euh, dans la délégation s'aperçoit l'international euh, sénégalais, sénégalais que vous avez donc décroché ici en direct. Il s'agit bien sûr de Erhaz de Diouf qui séjourne depuis hier ici à Ziguinchor. Nous l'avons vu à travers les réseaux sociaux. Il est allé se recueillir au niveau de la tombe de son homologue, son frère, son tout euh, son élément de lustre d'antan. Il s'agit bien sûr de François Bertrand Bokandé, mais à son nom. Vous s'aperçoit le Moustapha Mustafa Lodjata, Cruz de Ziguinchor, mais également M. Ibrahim Mendy de la TAPSA au niveau du ministère euh, de l'Agriculture qui accompagne. Il y a aussi le maire de la ville de Bignona. Effectivement également Lamine Keita, euh, le deal de la ville de Bidjona. Par la même occasion, nous, nous lançons euh, un, beau une, salutation en tout cas à notre très cher euh, correspondant, un monsieur qui a un excellent, un excellent, travail dans le Bignona. Il s'agit bien sûr de monsieur Lamine Badjan, clin d'œil amical à vous ainsi qu'à toute la famille Badjan depuis Bignona. Mohamed Sagnan, ça ne va pas tarder. Euh, après les salutations et la présentation des équipes qui vont donc euh, s'affronter dans un moment à l'autre. Euh, c'est la joie qu'on peut lire justement dans le visage des uns et des autres, à savoir les officiels, mais également ceux qui sont des compétiteurs, à savoir l'Université à Saint-Sec des par le biais de son équipe ASUC, mais également Larry Le nom de Larry nous allons y revenir largement au cours de cette finale, Mohamed Sagnon. Euh, comme vous l'avez dit, la finale est déjà belle parce que le coup d'envoi a été donné euh, par euh, la finale masculine. Les filles aussi qui ont montré leur performance. Il faut saluer la belle victoire de l'équipe de CMT Basket Club qui a imposé sa suprématie devant une bonne formation de la Réunion Maintenant, on verra si les garçons vont sauver l'honneur. Euh, cette équipe de la va certainement donc, euh, essayer peut-être de sauver l'honneur, on le verra. Mais je pense que ça risque d'être très difficile parce que cette belle formation du ne va pas se laisser faire et ça sera une finale avant la lettre. C'est Absolument, absolument. C'est des moments forts, Mohamed Sagnan vous l'avez dit on confirme tout cela. Donc euh, nous sommes dans, euh, dans un moment ici à Ziguinchor, il faut le dire, Mohamed, le basket, le basketball, je dirais, a fait de grands pas. Si on se rappelle, Président, les deux dernières années ici à Ziguinchor, on a l'impression que le basketball n'existe pas. Mais il faut le reconnaître avec l'arrivée justement de sol, sol Il y a beaucoup des choses Il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites. Parce que même au niveau de la politique dans les semaines à venir, nous aurons encore la finale des donc un fille comme un garçon. Et partout maintenant au niveau de la tête, les gens jouent au, basket. Président, nous allons dans un moment retrouver au niveau de la régie notre reporter Fatou Djokou qui a euh, donc effectué un reportage sur ces deux équipes passées sur le départ avant d'arriver justement sur cette finale. Notre consoeur Fatou Djokou a eu à faire un travail excellent là-dessus. Nous allons dans un moment à l'autre vous présenter ce travail de Fatou Djokou, focus sur ces deux équipes, les équipes qu'on ne présente plus ici à Ziguinchor. Il s'agit bien de Asuk, Asuk Baldé, le coup d'envoi voilà. officiel qui sera donc effectué par le coup d'envoi. va marquer le panier Abdoulaye Baldé qui va donc euh, certainement tenter un La joué de Diouf. La joué de ah, football. Il ne suit pas. <laughs> Là, c'est pas le football, hélas. Ça, c'est le basketball. C'est donc Baldé. C'est le maire Baldé, il s'apprête. Il va y arriver ou pas On va. Non <laughs> C'est exceptionnel les deux sont tous passés à côté. Direction Bignona, on va voir Bignona. Est-ce que Bignona va sauver l'honneur Non, Bignona. est <laughs> Bignona, que la personne n'a sauvé l'honneur. Ibrahim non. <laughs> Ça prouve nettement que ces messieurs-là n'ont jamais goûté le basketball. Il <laughs> à fait. fais à la fois. Mais la manière dont même c'est de lancer, c'est à revoir. Il a réussi Ah oui Le Il a réussi cette fois Finalement, elle a réussi. Difficilement. Difficilement, hein. oui. <laughs> On témoigne cela. Nous allons revenir euh, justement au niveau de la régie. Donc, euh, retrouver, euh, je vous l'avais dit, donc l'élément concocté justement par Fatou Djokou. C'est important avant de parler de ces équipes, c'est bien de faire des feedbacks, de revenir sur ces équipes en attendant d'en parler. Et pour, ce faire, je vous laisse donc des moments exceptionnels que vous ne pouvez pas rater. Ça fait partie Ouais. Ça sera chaud. Parce que l'ambiance ici au stadium Gata. Direction Régie suivre justement ce reportage de Fatou Djokou réalisé sur ces deux équipes. Suivons cela. Justement, donc euh, Mohamed Sagnan, je vous l'avais dit, dans un moment à l'autre, nous allons suivre le reportage de Fatou Djokou le Le coach de l'équipe de Bignona explique les raisons de sa défaite. Depuis le début du mois de Ramadan, les entraînements ne sont pas allés euh, comme ça se passait avant. Le jour, ça vient à compte-goutte. Pratiquement, il n'y avait que la petite catégorie qui était régulière aux entraînements. Bon, hormis ça, euh, les joueurs ont perdu le réflexe dans le match parce que il s'est précipité dans toutes les actions. Chacun voulait prendre le match à son compte. Bon, ça, c'est des, euh, des, tactiques qu'on va tout de suite rectifier. Le coach de l'université Asantec de Ziguinchor se réjouit de la première sortie victorieuse de son équipe et rappelle ses objectifs. On est satisfait, mais le, travail continue. Donc comme vous le savez, euh, le samedi passé on a perdu ici. Donc on est retourné pour mieux travailler. Donc euh, nous, notre objectif, c'est de, faire monter l'équipe en première division. Donc on se bat pour ça. Donc tout le temps, euh, ce qu'on va faire, c'est améliorer, améliorer. Aujourd'hui on a joué. On va essayer de voir les failles, retourner, essayer de régler ça pour, euh, euh, euh, perfectionner en quelque sorte. Venu représenter le premier magistrat de la ville, Momodou Lamine se dit satisfait de la mobilisation. Le maire a décidé d'ériger huit infrastructures sportives de proximité dans huit quartiers différents avec des plateaux multifonctionnels qui permettent aux jeunes, dès le bas âge, de pouvoir pratiquer le sport. Et le basket occupe aujourd'hui une place importante dans l'ensemble de ces projets. C'est parce que le maire veut également accompagner euh, les, basketteurs, accompagner les jeunes qui pratiquent le basket. Parce que nous avons vu aujourd'hui que Zéguin a beaucoup de talent dans ce domaine-là, à travers les belles prestations que nous venons de voir, que nous félicitons le club de l'université qui vient de remporter son premier match et nous espérons que la belle ambiance à laquelle nous avons assisté aujourd'hui va se poursuivre jusqu'à la fin de cette compétition. A rappeler que plusieurs équipes prendront part à cette compétition qui entre dans le cadre de booster le basketball local. Djoku qui nous a donc euh, fait un rétroviseur, a permis de revoir une décision à la mémoire de monsieur Dimitri Ndiaye. Dimitri Ndiaye qu'on ne présente plus ici à Ziguinchor. L'homme a fait un grand pas. L'homme a marqué son empreinte, monsieur Ndiaye. Ce monsieur qui a formé beaucoup de cadres dans le, dans, le basketball. J'en fais part. J'en fais part, justement. C'est émouvant de voir euh, un des produits de Dimitri représenté de telle manière justement le basketball ici à Mais à son nom, Dimitri Ndiaye, une pensée pieuse, une pensée pieuse justement à sa famille, à ses enfants. Nous vous laissons donc suivre l'hymne national avec nous ici au stadium Aline Sutewe Diata de exceptionnel, exceptionnel moment de sport, de joie. sur le stadium Aline Sitoé de Ziguinchor, nous venons donc... Il a le plein. Il a affiché franchement le plein. Et c'est pour la première fois qu'on voit un stadium archi-comble, archi Il le faut, il le faut. Pendant ce temps, nos amis euh, des Tam Tam, les griots qui sont à côté, sont en train de nous gratifier de belles mélodies, il faut le dire aussi. Justement, ça fait partie aussi. Justement, c'est la particularité de notre pays, le Effectivement. Sénégal. Le tam-tam et le Sénégalais. C'est vraiment, c'est le mille du en action. Vraiment, toutes les couches sont confondues. Donc, dans un même terrain de solidarité, rien que pour la promotion du basketball au niveau de la veine de Casamance. Alors, coach, pour cette deuxième finale masculine, euh, concrètement, je dirais même, euh, quel serait le discours des coachs Surtout euh, pour la maîtrise du premier carton. Mais dites-vous que l'équipe de la Ligue aura d'énormes problèmes parce que j'ai vu ces gosses qui sont toujours très bien, très vite et très efficaces en attaque. Donc j'espère que ça ne sera pas facile de côté de nos amis de l'Université 5 Vous l'avez tantôt dit, Président, cette équipe de la Diouf qui a donc battu à Sucre. Euh, dans le championnat. Aujourd'hui, nous allons assister à une revanche ou bien une confirmation, on le saura. Mais le match est doublé de danger justement. Voilà, donc euh, chacun voudra essayer de remporter ses premier coup. Voilà. Le premier coup du maire. Premier point pour l'équipe de On va voir la réaction de nos amis. L'université à Sansec de Ziguinchor. tire à 3 points. Tout Balle pour le numéro 11 en contre-attaque, Qu'est-ce qu'il va faire Il tire. Et il point et c'est 4 à 0 en faveur des étudiants de Ça chauffe déjà, ça chauffe, coach. Nous voyons que l'équipe euh, de l'Université Saint-Sec de Ziguinchor évolue avec des arguments. Des arguments très solides. À titre de rappel. remporter la première Coupe du maire de à titre de rappel, pour ceux qui nous suivent, sachez que donc euh, l'équipe de CMT, sinon l'équipe de Larry Diouf est en blanc. C'est justement l'autre équipe de Ziguinchor, euh, de l'Université saint de Ziguinchor, qui est en dossard jaune donc euh, pour cette grande finale avec beaucoup d'enjeux ici au Stadium Alisuto Diata. Il y a une pour l'arbitre, du numéro 1, numéro 11 justement. Donc sur les côtés, ça sera certainement. Mais actuellement, il faut emballer le match. Il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de rythme. C'est quelques premières minutes de, de, départ. Il y a beaucoup de rythme. Est-ce que ce rythme va continuer ou pas Non. Mais tout laisse à désirer que ce sera une bonne affaire. Je vous dis que, je vous dis que ça ne sera pas facile parce que suivre veut marquer son territoire et ce qui est sûr que Réunion ne va pas se laisser faire. Donc dès à présent, il veut prendre la température et mettre la pression sur l'équipe, la jeune équipe de Réunion. Donc on va voir comment on est du Monsieur Mohamed Sagnan, asu miri mbir yi xew xumb nañu mbir bi xumb na trop première édition mi nek na édition bu ala dawme wa azik ñu ngi noonu ak seen rassemblement bi de sa numéro 6 ñu nonu duguna attention manqué na pañe bi manqué na pañe bi waaw la défense de Larry Diouf le ci waxtu bi numéro 6 il demande waaw il est bon il est bon premier panier pour Larry Diouf Larry Diouf 2 Aziz Kane c'est perdu avec le meneur numéro 8 qu'est-ce qu'il va faire donc balle perdue ñàkk na balle bi bal ballon pour le jaune voilà pour le jaune bal pour le jaune waa ji na ci basket bi waaw xadar bi il faut mu nga ko wone de temps en effectivement ci waxtu boobee supporter Aziz ñu ngi toj tribune waaw

Manier plus fort. Ah ouais. Mohamed Sagnan, j'ai l'impression, j'ai l'impression de suivre une grande finale. Non, la finale est déjà belle parce que en dessous, wa Azik bu ñuy turbine bi li donc waxtu bi ñoom ñoo ngi faire beneen affaire la ñuy gis tey. Machallah, ça prouve 6. la Diouf 4 plus un lancé à. waaw. et c'est bien parti. ça risque d'être une rencontre très serrée. très serrée jusqu'à la dernière minute. Mohamed Sarr, regarde-moi les tribunes. Machallah, le sport en fait, le basketball en fait, il réussira ou pas Panier Ajoute 6, la Diouf 5. Voilà, un point d'écart. Juróom benn Larry Diouf mu ngi ci juróom. ndeysaan benn poñ rek mo len wutali. dara xewagul fi ci stadium Aline Sitoé Ndiata. dañuy doxal mu ngi dem asib mu ngi dem mu nga jéem am déet. La La défense qui s'interpose. Ah c'est un problème de gradient au niveau de la raquette. Donc les rebonds sont très importants parce qu'ils permettent d'assurer une attaque. Si vous perdez les rebonds, vous n'avez plus la possibilité de marquer. Alors Aziz, c'est le scoreur meilleur. Oh. Alors, ah, panier manqué. La réponse a été rapide du côté de Asip. On passe vite Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il va en arriver ou pas Attention, le dossier numéro 6. frappé. Asip qui est frappé ou pas Côte, Non. Ballon, Asip. C'est parti. La Diouf qui repart rapidement. Panier ou pas Panier, non, non, non, raté, non, C'est des paniers qu'il faut marquer. Ouais, Parce que les paniers qu'on va décompter après le match. Tout à fait. Et ça, ça des regrets. Ça, c'est sûr. Alors, tout pour le moment, la rencontre est serrée en ce moment dans cette Oui, pas de ronde d'observation, pas de cadeau. Les deux équipes qui s'affrontent comme des lions. Nous sommes 6 à 5. 6 pour à 5. Mais la réduction équipe très imposante de, dessous de raquette. Boga, qui a joué au Maroc, qui a été professionnel au Maroc. Quel match Quel match Exceptionnel. Ce Faute. joueur plus non. panier. Non, non accordé. Parce Oui. La faute a été commise sur le porteur de la balle. Donc le non-porteur de la balle n'a fait que tirer au moment où l'arbitre a sifflé une faute. Donc le panier annulé. Panier annulé. Donc Mais 5, il va devoir bénéficier, je pense, de deux lancers francs. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lancer franc. Non, c'est sur les côtés. Sur les côtés. L'arbitre a préféré mettre sur les côtés, mais il a attaqué le panier. C'est les règles. En principe, dans, les, dans, la nouvelle réglementation, quand vous attaquez le panier, si on vous empêche de marquer deux points, vous devez bénéficier de deux lancers francs. Très bien. Très bien. Mohamed Sayan, retenez que nous sommes bien sécurisés parce que nous sommes avec un connaisseur qui euh, connaît bien cette, euh, ce sport, le basketball. Pratiqué. Oui, justement. <laughs> mais pour ne pas dire autre sport. il on parler de volleyball. justement récemment à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. waouh. et de le point. inoubliable Même mais nous disons merci à la génération au groupe Média du Sud. Merci. Qui a eu un excellent travail à Bobo Dioulasso, qui a été remercié par la radio radiodiffusion télévision du Burkina Faso. Ah, c'est évident, c'était évident. Parce que c'était une équipe de Ziguinchor qui est allée pour mieux le maillot fallait les accompagner à Burkina, au Burkina Faso et c'était exceptionnel. Le travail était excellent. à tous ces athlètes qui étaient là-bas avec euh, l'administration de Sankaba Volleyball Club. Retour ici au stadium Anisitoe Gata. Nous parlons aujourd'hui basketball. Larry Diouf à c'est la grande finale. La grande finale à l'instant, 3 points manqués côté Université Hassan de Ziguinchor, récupération. Euh, l'équipe adverse, Larry euh, qui va essayer donc de... Avec Arro. Voilà, ah, attention. On rate, on rate, on rate occasion pour Assou. Le score n'a pas encore changé, il y a de cela 2 minutes et c'est parti, 3 points. 2 points, 2 points. 3 points, oh il a violé, oh. il a touché à la ligne. Ça fait 2 points, 2 à 3 points. Ah ok. Il a mordu. Il a mordu la ligne et du coup c'est 2 points au lieu de 3. Ça fait 8-6, faveur. On commence, à, on commence à creuser l'écart. Hein. Ouais. L'ambiance que vous sentez à l'instant dans les grands gens du salon du Diata. De l'autre côté, nous avons la troupe d'Alekaza qui assure l'animation. 5-8. L'emblématique, c'est 3 points finalement. 5-8, c'est 3 points. Voilà. Et 5, non pas 2 points. 5, la table a rectifié. 5-8 pour euh, Azuc Azuk. Attention, Arejo qui va essayer donc de riposter. Mais il manque Mohamed Attention, profondeur. Mohamed Sagnan. Deux points non manqués. Après avoir observé, ces, quelques premières minutes, président, sans nul doute, il y a du talent à Zignation. Deux points. Il y a du talent en basketball. Oui, il y a du talent. Franchement, il y a du talent. Ces équipes. Seulement, il y a un problème. Toutes les équipes de Show ne jouent pas avec des structures d'attaque. Uh-huh. Les gens font que du groupe basket à la hâte. Donc, rien n'est mis au point attaque. Si bien que c'est un basket libre. Or, maintenant, il faut mettre des structures d'attaque pour gagner. C'est un connaisseur qui parle. Après, cela. Il cherche la solution. Mais jusqu'ici, il peine à franchir cette défense solide de l'Université Hassan Ziguinchor. On manque ce panier côté Azuc. Récupération, la Diouf. la Diouf, Deux points. Deux points. C'est beau. Nous suivons à l'instant cette grande finale. En tout cas, clin d'œil à tous ceux qui nous suivent à travers notre plateforme digitale. Nous vous remercions. Vous qui nous suivez en tout cas, merci pour le choix. Donc actuellement, Larry Diouf est en train de faire une défense agressive très haute. cest fait que jusqu'à présent, les gens ne parviennent pas à scorer au niveau de l'université, les gens ne parviennent pas à scorer. Une manière de couper ce cordon ombilical voilà, de cette équipe euh, de l'Université Saint-Sacré parce que quand nous regardons, cette équipe est présente sur le plan offensif et sur le plan défensif en même temps. Oui, oui. Mais cette fois-ci, je pense que ça sera la bonne. Je pense qu'il ne va pas perdre ses balles. Attention, il a, été, pris par euh, deux adversaires. C'est une tactique défensive. Hein. Le marquage à deux. Marquage à deux, c'est pour obliger le gars à ne pas trouver l'adversaire qui pourra remettre la balle. Donc, si vous continuez la balle pendant 5 secondes, donc vous perdez. Donc, si il n'y a pas possibilité, donc c'est entre deux. Le coach Magaï de la SUC qui donne la voix à ces poulains. Allez, allez, foncez, c'est possible Nous pouvons remporter cette finale face à une, équipe de Larry Diouf Tu ne laisse pas. Il est bon. Il est bon. il est bon. C'est dommage, les gros cylindres, il faut les empêcher de ne pas rentrer au niveau de la raquette. Effectivement. Sans quoi, quand il rament, il crée des bobos. Effectivement. Donc, en principe, c'est accorder plus la faute un avantage alors. Oui, on les aura points. sont les joueurs qui jouent au poste 5. On a, les deux points du panier. Plus encore. Plus. Euh, encore plus la En principe, on va voir l'arrêt. Non, il dit qu'il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, de l'arbitre. Encore deux points quand même. Vous faire remarquer ce bain de foule aujourd'hui ici, c'est exceptionnel. C'est des rencontres rares. Aujourd'hui, on a l'occasion d'assister panier. Exceptionnel. Exceptionnel. Trois points. Oh là là. Larry Diouf. Quelle équipe Larry Diouf de Ziguinchor qui s'affronte à celle de l'Université Assamsec de Ziguinchor. 3 points. La point de Boga. 3 points. Point. Une réplique. Oui. C'est la réponse. C'est la oh, réponse. C'est la réponse des 3 points. Du berger à la Berger. Effectivement. Oh, oh, li neex na. trop. Machallah. <laughs> Attention. Marché au départ ça montre que le niveau y est. il y a le niveau. Les moments vont manqué en première finale si points c'est vrai. Oh. les gens les filles n'ont pas osé. voilà ici les garçons osent. il y a des rebondeurs redoutables. tout à fait. au rebond les équipes vont à chance les garçons. il faut redoubler justement des efforts. pour que trois points. manqué raté manqué. Mohamed merci à la 10-12. Aujourd'hui, en tout cas, il faut redoubler des efforts en tout cas, pour que ces équipes de Ziguinchor puissent être parmi l'élite du basketball au Sénégal. c'est possible. Ça très difficile. C'est l'un des objectifs euh, de cette finale, euh, de, cette compétition, je veux dire. Deux points, deux points, Pour la commence à s'imposer. Il il y a baisse de régime du côté de nos amis étudiants. Un pressing tout terrain par le pivot sur le numéro 11, le meneur. Donc, il y a baisse de régime. Il n'y a que le à le numéro 15. il, a raté. il a raté. C'est exceptionnel. Assou ci waxtu le double ballon d'or là, c'est Ousseynou Diouf Bon, ngi nous di dem. Euh, parce que quoi que l'on puisse dire il a été jusqu'à oui sorina, trop. venu à day suis pas bu dina fi des suis fi trop. trop Là c'est il est sans façon. accessible en tout cas merci merci pour ses comportements Là c'est jouf. ici. pañe. pañe bi yomb na ko. yomb na trop dafa marqué dafa génn inside. après mu def inside gars yi topp ko moom mu def out dafa def outside après mu def inside. parce que euh, défenseurs yi boo gisee laaluñu ko faute bi la ñuy daw. waaw mais dafa nax gars yi pensant que day tiré mu def outside après mu def inside. Oh, oh. gars yaakaaru ni day tiré. waaye coach li ni bëri na de. Ah. coach dafa dafa xam affaire yi loolu mooy wax

il faut 14 14 la fin de ce premier carton. c'est tendu c'est tendu. un carton serré. serré 14 partout. oh. oh. les nit ne sont pas jetés de. waaw mais euh, waaw ma bëggoon xam ndax basket day am égalité. mais day am mais boo amee égalité ne prolongation ci fin bi. prolongation day am waaw day am prolongation. ndeysaan. loolu amati match bi ay cas yu raar la. non bari na. bari parce que vous parlez, égalité dans 5 minutes sommes sommes 5 minutes. Donc, football football dans les 15 minutes. mais que dans les 15 5 5 vous gagné on est bien sécurisé. parce que nous sommes en compagnie. Ah, donc quelqu'un euh, qui connaît. retour ici au stadium. panier exceptionnel. oui accepté ah, ça, ça, non, très bien. Non, attention, attention, parce que quand est-ce qu'il a contrôlé la balle Est-ce qu'il faudrait nous rendre une seconde modèle. Wow. Donc, est-ce que le panier sera validé ou pas On va essayer de voir. En tout cas, ça, Donc, ça bouge du côté du staff technique. Est-ce que les trois points seront validés ou pas On va voir avec le, avec le tableau score. Voilà. Vous temps mort là non le premier la premier carton premier carton bi. premier première minute jeex na <laughs> tellement que euh, le match est serré. la finale c'est une très belle finale qu'on est en train d'assister ici. mais en principe on na que 17 14 en principe en tout cas.

et ça se voit ici au stadium. mais yaram daw na parce que boo xoolee ñaari course yëpp. doom yi dem c'est la Souleymane Dimitri oh, Ndiaye. un vieux qui a tout fait pour le basketball. 14 14 maa ngi rappelé en 60. dañu en 76 ñu dem semaine nationale docteur Gangi xool. Dimitri mu ne ko il faut nga jël repos 10 jours. Dimitri mu jógewal hôpital mu ñoo entraîné ñu mu daanu ci terrain bi. loolu da nga ko ku mun ku bëgg sport ku bëgg Casamance moo koy def. Oh. moo tax yal na ko yàlla xaar yaar ñeneen. loolu rafet na voilà waaw père Dimitri Ndiaye. qu'on ne présente plus. non c'est un monument c'est un monument en tout cas. c'est une référence. parce que même. Congo te Zaïre ñoom Langonza la Komisolo Bampoyo bëggoon nañ ko jël après s'arrêter en 84 je préfère mourir au Sénégal préparer en casement, plutôt d'aller au Zaïre on lui a tout proposé quel patriotisme Lolo Forna ça me fait penser à gilles François Bocandé sur le football retour ici pour vous faire vivre ah. ce deuxième carton de cette première 8 euh, ans. Mm-hmm. Les, les gosses, ils ont changé de stratégie. Donc maintenant, c'est la défense homme à homme. Donc on bouscule tout le monde. Tout le monde participe. il fallait s'y attendre, coach. Voilà. Il fallait s'y attendre. Ils sont jeunes, ils ont dit qu'il faut qu'on change de stratégie. Donc il faudrait qu'on fasse le boxing tout, terrain. Maintenant, c'est l'aspect physique qui va primer. L'équipe la plus prête va gagner. Donc ils se sont dit qu'ils ont changé de stratégie. Et là, euh, nous voyons cette équipe de la Diouf qui vont. Ces joueurs qui vont. Attention, le panier validé. Très bien. Ils l'ont reçu ils ont réussi à percer cette défense de l'Université à sec de Ziguinchor. Et ils ont concrétisé. Et là, nous sommes à 18-14. Donc, les premiers minutes, Azuc a encaissé 4 points sans ne pas marquer. Donc, le temps mort demandé par le coach pour avoir quelques correctifs au niveau de la défense. Ah ouais. normal. Ah ouais. Ça fait partie des règles ndaxte parce que nekk na li nga xamante ne ci minute yu njëkkee boo naagoo rek. ñu mais gars yu bal alaxira waaw waaw Paulin de vingt secondes. gars yi marqué na deux points quatre points. il faut être vigilant concentré sur tout le terrain. ndeysaan mu nekk lu am solo ay waa Régia Ngok. waa Régia waa Régia Ngok. mais mais mais félicitations job. <laughs> mais ah mais il faut remercier aussi à nos champions. Je c'est que vous voulez le Sénégal. Oh. Burkina Faso Burkina Faso. voyage Sénégal voyage à trois points. Oui, belle réplique. Oh là là. Belle réplique. Ils sont revenus en force. Ils sont revenus Donc, en bon cours de Madjaou. Magaï a fait un bon cours Oui. Magaï de Asuka Il est bon. Nous l'avons tantôt remarqué ici au stadium à travers ses œuvres. supporter yaa ngi noonu ah Étudiant Ndiaye elle donne de la voix. ginnaaw neex na de Mohamed Sagna. supporter yaa ngi noonu <laughs> supporter yu ala daw mel waaw waaw waaw. moom buñ fi fanaanoon sax baax na. neex na ba pare. ambiance bi fi. Youssou na bu ñu yemoon sax mu ne. quel pivot. oh, oh. oh là malheureusement. bañe bi waroon na dugg. et il commet la faute. il rate le panier il commet la faute. tout à fait tout à fait. ba tey baa ngi noonu. jegante 18 17 18 17 serré c'est serré coach lii Metina non Mitina. donc fu mu l'équipe la plus concentrée mooy gagne et la plus déterminée ça c'est sûr vengeance ou bien confirmation dina leer dina leer ba kanam a coupe bi gars yi dañu ne day dem wala day dem université xale yi lan lan day ah

C'est parti. Deux points. Deux points pour euh, Pour euh, cette équipe de Larry Waouh. Légui, on va essayer de voir. Azouk Foumenekani est en retard de 3 points. 20 à l'Aridouf. 17, à, 17, 20 à Laridouf, 17 à Azouk. Deux points. C'est parti. quoi à moins 1. Azouk est à moins 1. Azouk est à moins 1. Larry Diouf, mon ah lii de moom doy na waar. yaa ngi gaa ngi joué final ci kawam en tout cas. mu doon jongante bu serré. daf ci def basket daf ci yokk dafa moo tax arbitre a été très vigilant mu ne marché ballon Larry Diouf barre à sucre. en boxing. voilà ah est très agressif c'est les deux numéro 4. en tout cas balle perdue. est de xumb il va faire la. non malheureusement il est passé à côté Pour l'action, action c'est reparti rapidement du côté de Larry Diouf c'est serré non. c'est raté en tout cas. Donc, accorder plus la faute. Ouais. Donc, va va bénéficier d'un lancer franc. Il a marqué deux points, plus le vrai sport le vrai sport là, vrai, vrai, vrai, vrai sport là en tout cas. Mohamed Sagna de l'autre côté, wa Kaza. Kaza. Waaw. Am na benn waay bu à côté mu yëngal. <laughs> Wa Rézi, feeñal nañ ko En tout cas, wa Kaza ñoom itam ñu un leen di bu a Raté. Raté malheureusement. Rebond Azik. Attention, il risque de perdre la balle. Il est bon, son ah, il est, bon. Le dossard numéro 12 est bon. Faute volontaire. Bon. Faute volontaire. Il a évité à ce que le gars marque. Il a fait une faute délibérée, mhm. mais en principe, c'est une faute anti-jeu, faute intentionnelle. Donc, pour obliger le gars à tirer deux points. Donc, s'il n'est pas vigilant, ce n'est pas à droite, il risque de ne pas marquer les deux points. Très bien, Mohamed, nous non c'est à Arbitre, arbitre. Nous avons arbitre. le miri. arbitre. gis nga stratégie bi Mohamed gis nga gain bi. waaw empêché na ko mu am deux points. léegi def day def remise sur les côtés. ndeysaan. yaa Tamor. Tamor Tamor la laaj. Tamor. da ciy bokk da de. kon ñuy wax joueur yi waaw de temps en temps ko ñu di joxe ay directives. Ndari Diouf moo demandé Tamor. ah léegi. C'est un match entre courses. À chaque fois qu'il y a temps mort, il y a une nouvelle situation qui se crée. Ouais, ouais. Et, puis, et puis les coachs, ils sont tellement concentrés à ce que duñu bëgg dara raw ren daal di ma concentré si seen. mais fii boo concentré dafa mel ni ngay nelaw ngay dawal di nelaw da ngay dérailler. gars bi même les même les joueurs sont concentrés les arbitres ils se donnent des consignes. il faut il faut être très vigilant parce que à la moindre erreur rek match bi basculer. c'est sûr. Il faut beaucoup de concentration pour arriver à bout, en tout cas, de cette finale. Mabel Sadia am na ku ma gis fi mu ngi mel Mani Touré bu génération foot. ouais, maintenant, naa mu doon moom. mu mel ni moom la de. c'est une activité qui réunit. toutes les disciplines sportives du Sénégal. parce que parce que pour nous, ñu aayee. waa quand on dañuy ñëw teewe waa football la ñuy

waa Larou Diouf ñoo jëlaat avantage waaw mu nekk lu am solo premier carton bi gis nañ ñi 14 14 14 14 ñu ñëw deuxième carton bi Larou Diouf marqué ah, encore Rawat wa université Assane Seck Sigi Ziguinchor mais actuellement c'est le banc qui fait la différence ouais. parce que le banc de n'est pas trop trop riche en matière de pointeur. Donc ce qui fait que ça pose problème parce que les joueurs ne sont pas trop interchangeables. Voilà l'attaque attaque. Ah dafa mel Nak Fumutoli, Il y a basculer ci beneen côté bi. parce qu'actuellement c'est sur le banc parce que les joueurs qui viennent du banc sont ceux qui font la défense. Tel n'est pas le cas pour Azuc. Donc il faut que le rôle, des joueurs du Douga quand même, qui se disent, son option c'est assurer quand même quelque chose sur le plan offensif. Ah, il faut que donc le coach Moukholat Miri. sinon dal. Ah, La coupe s'approche de plus en plus de la La Diouf. moi Diouf Mohamed doucement. en tout cas, loin de la, de la fin. <laughs> Qu'est-ce que ça va donner Est-ce que AJC va se laisser faire 25, 19 25-19 25-19 et c'est la Diouf. waa il a fait des pour concrétiser. ça c'est Azik il tourne avec un seul scoreur moi numéro 9 bi. donc le numéro 15 est sorti il ne fallait pas sortir le numéro 15 parce que c'était le pointeur maison moi, Bouga. donc actuellement ils ont un seul scoreur et les gens mettent la pression sur le numéro 9 qui est le scoreur. Oh, oh. donc on l'empêche de marquer. Président, ça prouve nettement que le deuxième quart techniquement il ngi am. technicité bi mu ngi oui oui parce que pour les premières l'ampleur du coup, côté de, de, de Azuc, si deuxième quart là, amu fofu non. Parce que les gosses là, c'est un rouleau compresseur. Une fois que nous avons avantage avec 10 points, ils seront très difficiles à rattraper. C'est comme pour Dembe Bignono, il y a des Bignono, il y a des Dakar, c'est difficile. Des mythes. Ah, ouais, des mythes. Parce qu'il faut jouer en rétroviseur, il faut contrôler à distance. Voilà mon image, Mohamed Sadio. Voilà mon image, voilà ma image président. Wa régie wa président way. Jërëjëf. Oh. Image bi rafet na. <laughs> Image bi ça me rappelle lu bari. Ballon bi rafet na macha allah jërëjëf ça me rappelle lu bëri. réalisatrice bi war nañ ko may cadeau. il ballon de mais y a une forte mobilisation du côté des dames. waaw waaw waaw ça signifie que les dames commencent à s'intéresser au sport. macha allah waaw. ñu remercier sunu sœur yi sunu jigéen yi ñëw tey. waaw bàyyi seen et mention aux étudiants qui n'ont pas encore démérité. bien vrai qu'elles ne donnent plus de la voix mais c'est le sport. ñu ngi nonu mais nee tant que arbitre bi sifflé wul match bi meuna basculer à tout moment. c'est sûr légui fu mu toll nii Université Assane Seck bu Ziguinchor ñoo nek ci zone de turbulence. waaw xam né coach baangi xol xool nu muy fexe pour ñu génn ci zone bobu ñu meuna rattraper parce que sinon ñaari pañe bu amaatee rek li nga xamantene moy écart bi day yokku donc wa Université Assane Seck bu Ziguinchor manqué na pañe bi. quelle défense attention. c'est c'est validé cette fois-ci, c'est bon. validé. C'est bon. C'est validé. Mais nous voyons que la défense de la Redouf est présente, très présente dans ce deuxième carton. Voilà, voilà. Donc, comme je vous l'ai, je vous dit, donc il a fallu la venue du numéro 15 pour que l'équipe adjective ne score. Ah, manqué Nanyou oui. Manqué encore. Et voilà, nous voilà. manqué. Précipitation et vitesse, les nuits confondent. Il manque cette occasion. Attention Pas dans la boîte cette fois-ci. Ouais, raté. Nous avons dit Aziz, de tirer maintenant. 3 points, Serso. Sorti Donc, contre l'Université Au niveau de Hassan il faudrait qu'il gère les rebonds. Tout à Parce qu'il me semble que l'Aridjouf euh, Larry Diouf mieux commencer à contrôler les rebonds offensifs. Ah, ah. Parce que pour contrôler les rebonds offensifs, nous tirer, nous gagner, donc ça pose problème. Perte de balle, ou ouais, Astuk. Accordez plus la faute. Ils ont profité de l'occasion pour. Euh, ñu avons ñi nga parce que nous avons naagu waaw waaw du parce que ils mm-hmm. ont raté deux paniers faciles deux paniers faciles et là euh, ça se répercute sur nous. waaw waaw parce que moom loolu la mënoon nañ taxaw mais ils ont préféré jouer au volleyball claqué ko donc euh, voilà Azuc est revenu encore 27 23 4 points 4 points d'écart bu ñu 25 27 24 27. Mohamed dëggal mu nekk 3 points. Mohamed dëggal tënk yi. ndeysaan dëggal lii. ah est-ce qu'il est à droit. oh c'est le mal des Sénégalais ils dafa neex si xol. dëggal lii rek. xale yi mën nañu wéy de Mohamed. ba internet yi nga xamante ne ñu ngi si diaspora bi Mohamed. waaw waaw ñu leen di siyaar. xam naa ne ñu ngi kontaan. ñu ngi naan Ziguinchor lii moo fa tey. ay eh waay jaarale ko ci xarala yu bees yi jaarale ko ci groupe média du sud l'officiel jërëjëf ci youtube bi ak ci facebook bi ñu ngi cay teewlu cant ak gërëm ñeen leen yéen waa diaspora faute faute du meneur changement donc aye ci sol Je reprends, C'est le numéro 12. Tentative Raté. Qu'est-ce qu'il va faire Le meneur, il tente, il renverse en situation de 3 points, il tire et il rate. Voilà. raté. di profito du nuyu ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre ci réseaux sociaux yi rawatina ci YouTube bi dëgg la Ousmane Sonko mi naan allé waa CMT ah moom mu ngi doon supporter équipe féminine bi du Ousmane Sonko opposant bi de <laughs> waaw Ousmane Sonko du opposant bi bi <laughs> beneen Ousmane Sonko la moom nee na CMT <laughs> en tout cas il l'arbitre ñu sur les réseaux sociaux yi Mohamed on ne peut pas ne pas les saluer en tout cas parce qu'ils ont pris de leur temps de leur connexion ouais. pour faire euh, un clin d'œil sur notre plateforme digitale mm-hmm. afin de suivre de loin ou de près cette grande finale Coupe du Maire ici au stadium Aline Sitoé de Ziguinchor première édition une belle finale qui nous fait rappeler le monsieur multidimensionnel, Monsieur Dimitri Ndiaye, incontournable. Paix à son âme. Et qu'Allah l'accueille dans son paradis. Clin d'œil à sa famille, à, son, à sa fille, sa fille Ramatoulaye qui est une promotionnaire. Merci vraiment à toute sa famille. à Alassane Diallo depuis euh, Oussouille. Léon Sambou, SS Papaye, Sidi Manga, entre autres, ils sont scotchés. Merci à nos amis de Kachouan. Kachouan. Kachouan, euh, c'est vers Wendai, je connais bien. Très bien. De un bon coin Donc vous n'êtes la de naa Mohamed Sadio. <laughs> Ben dégg naa dégg de bëgg nga dëkk boobu. dëkk bu am solo la qu'est-ce qu'il va faire. ah là il respecte plus les structures d'attaque un pivot qui se permet de s'ériger en playmaker, ça devient compliqué. Marche Bangiway, le score est pour le moment de 27 pour la et 23 pour euh, Wa Il fii moom un coach parce que actuellement. Les gens de Larry Diouf, ils veulent à tout prix faire la différence. Il faut que nous négocions les attaques. Ah, c'est le numéro 9, le scoreur. Qu'est-ce qu'il fait encore Il joue à la marque de Jordan. Ballon perdu. Fort. Ballon contre favorable. Il rien. Ballon perdu. Ma Ça chauffe au niveau de la Sambou. ñoom ñoo nekk ci xarale ya waaw fu ci lom ngay baye ci dara maa ngi leen di siyaar borom image yi yi waa régie amee dëggal la naan ambiance n'est-ce pas Marie du Cissé <laughs> lii la naan ambiance nekk lu am solo di siyaar caméraman yi Seku ah, Seck mais belle vue belle vue ndeysaan c'est superbe super joli Jili Bagdad fàttewu ñu la Jili Jeeju Famara Goudia bi Elder ñoom Ahmed Sarr fàttewu ñu leen ñoom euh, Sidi Manga di jë sax te moom amul le grand rendez-vous du samedi soir te sañu fi wax samedi soir le la tey day xaar moom day xaar tey le score est de 27 23 ba léegi ça n'a pas bougé c'est difficile hein Et on est à 1 minute, euh, je crois, 1 minute 43 secondes de la fin de cette euh, carton. Il reste 1 minute 39, 38, 37, 1 minute 35. Ça montre que coach marche plus serena. Marche plus serena, c'est C'est vrai, c'est vrai. est tour final. Oui, c'est une finale. La revient à à 25. 25. 2 points d'écart. 2 points. 25 27 deux points d'écart. Simon Mouini, l'homme de Bobo Lasso. suñu xarit bi Simon Lawine Cissé ñu ngi borom photo attention perte de balle. perte de balle énorme perte de balle de la part de la donc euh, heureusement que Azik parvient à se concentrer et à, parvient à scorer ses pertes de balle donc ce qui fait que les gens sont à moins deux, Azik est à moins deux. Mais ce qu'il faut noter, que il ah, y a une stratégie qui est qui nii ah, kii mu ngi il teg deuxième équipe c'est-à-dire que les joueurs les plus utiles on les repose pour une minute donc vous donc tous les grands joueurs les grands scoreurs qui sont sur le banc parce qu'il reste plus qu'une minute à jouer Aziz qu'est-ce qu'il va faire la Redouf euh, qui a failli creuser l'écart, mais malheureusement, ils ont raté ce panier. Ils l'ont manqué. Lazu qui revient. 27-27 à 21 secondes de la fin de ce deuxième carton. Oui. Donc, même scénario que le premier carton. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, en basket, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, 19 Tout est possible. 14, 12, 11. Ça évolue. 29 27. C'est ça le sport. 6 secondes, secondes. 5, 4, 3. Qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer de tenter. Attention Il l'a réussi oh, oh, oh. Ouh là là Waouh Au money time Au money time 39 Aziz qui prend l'avantage à la mi-temps. À la mi-temps. Oh oh. Comme d'habitude. Li rafet na Waï lii neex na waay. lii a neex dafa war a. waaye lii neex na waay gaa yaa fekk. américain gaa yaa daanu leer. lii neex na waay. mais jërëjëf waa GMS. <laughs> ku toog sa kër gis. bu baa mais loolu liggéey bi daal. rafet na te baax na. kontaan waa Azik. mais bu yemoon fii sax mu neex. ah bu yemoon sax mu neex. waaw bu fi yemoon lii de moom neex na ba waa Azik. Azuc qui prend l'avantage. 30-29 à la mi-temps. 6 À quelques secondes. 6 secondes, vous marquez 3 points. Oh, là, c'est typiquement américain. Ouais. Lycée américain. Wow. Gauche, lycée américain. Parfois. Pour vous dire qu'en basket, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tout peut arriver. c'est sûr ndeysaan. la balance mun na basculer à tout moment. Assane Diallo sama waa ji depuis Cap euh, depuis Oussouye na ci dara. waaw Assane xam na ci dara. waaw ancien basketteur la Assane Diallo ñu ngi koy siyaar. c'est vrai depuis di profité di nuyu suñu xarit yu nekk Kabisa FM bu Oussouye. ñoom di nuyu suñu confrère yu nekk FM Awañaamu bi ñoo na. waaw ñu ngi leen di baax a baax. Ah, waa Kasumay FM. waa Kasuma FM ñoom. Ndour fàttewu ñu Ndour suñu xarit bu baax bi ñoom Ousmane Ousmane Cissé. waaw ndeysaan waaw instant Mandian. instant ay ay confrères yu am solo yu disponible. dëgg la dëgg la macha allah ñu ngi leen di siyaar. alors di gërëm Laas suñu caméraman bu ñaawul bi ndeysaan. mais eh bu leen fàtte suñu caméraman Sadio. il a fait un extrême boulot. l'homme de Bobo Dioulasso pas Bobo c'est l'homme de Bobo Dioulasso. assuré euh, reportage bi ko gratuitement la radio Burkina Faso. Je te un Bobo Dioulasso je suis lekk à Tchétché. à Tchétché en tout cas merci merci. vraiment coach coach match bi waaw. mais match départ la nekk match de confirmation foofu la doonee yàq kii defa bëgg a wane maalam kii bëgg a jël révolution. Mohamed Sagna Mohamed Sagna am image ma gis. Ignace Ney mu ngi basket. Ignace Ney. eh, eh, eh Ignace mais lañu Ignace. way gay waaye may la Ignace way Ignace. Ignace Ney. gay yi wala Ignace. Ignace Ney bu su def Ignace Ney sunu doyen mo ngi wane moom il était talentueux. il était talentueux il reste talentueux. waaw Ignace Ney en tout cas. Ah. c'est le doyen. quel est El El c'est les confrères qui euh, ñoo ont ne ñu c'est très bien et aux autres confrères qui sont ici depuis euh, le début euh, de cette affiche. En tout cas, merci. Merci d'avoir accompagné la Ligue régionale de basketball. Merci de

ñu ñu am le formateur le formateur des formateurs. oui mu ngi noonu. ñu laaj ko il a eu certainement des statistiques pour wax ñu. nous mu gisee li nga xamantene moy première période. bu final bi nga xamantene ne opposé la Diouf ak euh, Université Assane Seck bu Ziguinchor ñu gis ni euh, c'est des équipes nous avons une détermination pour am solo coach formateur des formateurs avons une première mi-temps waaw ni ko que basket bi yomb na euh, le seul hic que il y a plus de précipitation encore comme euh, le premier match des filles hein. Euh, le constat qui est fait il que déjà, y a y trop de pertes de balles il y a trop de perles de balles. Bon, c'était euh, au premier carton. Au premier carton, euh, le score était de 14 partout. Donc au deuxième carton, bon, c'était Larry Diouf n'en a marqué que. Où est euh, en a marqué 15 et Kitamit en a marqué 16. Donc 14-16 au, deuxième, au deuxième carton bon euh, li moi constaté que Niki, Larry Diouf commencé na par rapport à la défense de l'université parce que l'université à Sansec. parce que l'université à Sansec, depuis le début de la rencontre jusque là ils ont mis en place une défense 2-3 alors que tout le monde sait que Niki, pour attaquer une défense de, de, de zone, ce sont des intervalles. Intervalles, il est mieux attaqué, plus la ligne de fond. C'est ce qu'ils parviennent à faire. Et bon, aussi, il y a eu une bonne réussite de tir aux trois points mais je pense que la deuxième mi-temps sera encore euh, beaucoup plus intéressante parce que toutes les deux équipes sont très très très déterminées mais il doit falloir quand même qu'ils s'organisent encore mieux au niveau des euh, des attaques. tu vois bi bien, ngi nous li nga euh, et nous apercevons l'ancien ministre Moussafa Lodjata mu ngi noonu di ñëw pour euh, remettre trophée bi maire de Djignaki actuel directeur voilà voilà moo jiite Crous bi Ziguinchor c'est ça Moustapha Lo Diatta ñu ngi noonu di joxe trophée coach Nak, fu toll nii nous sommes à la mi-temps quels seraient les discours des deux coachs euh, parce qu'il faut se mettre à la place de tout un chacun hein. bon ça était moi le coach de Larry Diouf je vais essayer de faire monter plus mon équipe euh, par rapport à la défense, euh, par rapport à leur défense. Euh, l'idéal serait que, parce que cette euh, Hassan Sek, a deux bons meneurs de jeu et Mouri jouait avec deux arrières. Donc Hassan Diouf Mouri jouait avec deux arrières. L'idéal pour que Larry Diouf arrêter il fallait faire une chose Moins que niquer faire de sorte que les deux meneurs là ne parviennent pas à prendre le ballon et de l'amener donc c'est les empêcher de de de de prendre le ballon et leur permettre de jouer dans le 3 contre 3 s'ils jouent dans le 3 contre 3 Larry Diouf c'est joueurs joueur physique apparemment donc euh, suñu fait les deux meneurs de jeu donc nous normalement parce que nous sommes intérieurs ils sont plus mobiles que les intérieurs de la ZUC. par rapport à ZUC aussi bon, c'est un pourcentage de réussite au tir plus ou moins élevé mais euh, on a un joueur comme le 15 Boga donc l'idéal moi, donne que c'est lui faire parvenir le ballon parce que c'est un joueur qui est lourd donc Mom, il devrait jouer surtout en position de poste euh, en poste 5 pas. mais malheureusement moi, il préfère sortir et tirer C'était les les paniers qu'il a réussi aussi c'est sur euh, un coup de tête jël l'a l'a user de sa force pénétrer la raquette Lolo aussi, c'est un atout pour lui, s'il parvient à le réussir. Mais pour ce fait aussi, il doit falloir que Larry se euh, reconcentre davantage. Bon, ils parviennent quand même à attaquer la défense euh, de l'université qui est la 2-3. Mais malheureusement, euh, ils veulent coûte coûte entrer. Alors qu'ils avaient un bon pourcentage de réussite au tir. Donc, tirer le Benyom, nous ici, ensuite, le Doré Dougou Sibir. Mais, Yang tiré, tu réussis mais ensuite nga bugg tout bolé touti quoi parce que xalé <laughs> mu bu am finale de la coupe euh, du maire ci basketball feulé Amérique. ñu wax ci Copa Amérique ci diggante Argentine ak Brésil final bi door na ñu ngi ci euh, fukk ak euh, ñu ngi ci juróom-benneel juróom-ñaareel minute ci diggante Brésil ak Argentine ndam demagul ndam dikkagul dinañ ko suivre de près xam na balaa ñuy pare fi dina am évolution ci wàllum score bi coach nag euh, fu mu toll nii gis nañ ni mm-hmm. équipe bi nga xamante ne mooy la Diouf ci premier quart bi ñi nga xamante ne ñooy waa ASUC dañ leen mënee bu ñu ci deuxième quart-temps bi Larou Diouf pour renverser tendance bi bu 30 secondes pour ñu dem mi-temps Assurer mu assuré 3 points mu jëlaat avantage bi mu écart bu 1 point. Waouh, le manque de concentration de la part de la euh, de Diouf parce que yow boo dugalee panier il ne reste que cinq secondes à jouer mais waroon nañu marqué nit ki bañam bañ ah, tiré ah, quitte à ce qu'il fasse au moins une faute Bouboba, boobaa xëy que deux lancers francs pour ñëwee dañu dem à égalité mais quand tu ne bàyyee pas joueur de son de la zone arrière pour tirer réussir un panier au buzzer mais moment où il indi écart ou un point d'écart bi c'est loolu day gën a may confiance Azuc. ah waaw waaw waaw waaw surtout que le meneur là mon mu ngi tiré depuis boobu. waaw leneen lu ñu mën a wax si euh, technicité bi ñu gis. Hmm. Euh, ci euh, ñaari coach yi. Hmm. est-ce que du mbir la bi nga nga ko parce que gis nañ ni. Hmm. ils étaient tellement concentrés les deux entraîneurs. Ah oui, mais parce que c'est la concentration du début à la fin. Parce que l'entraîneur doit être capable de lire ce que fait l'équipe adverse, et en défense et en attaque et ensuite essayer de proposer quelque chose à ces joueurs pour qu'ils puissent euh, mieux aborder la défense, les défenses et les attaques adverses. C'est très important en tout cas. La présence euh, des coachs dans les rencontres, c'est intéressant et puis ça joue beaucoup en tout cas en termes de résultats. Maintenant, on va voir les deux dernières euh, justement euh, euh, partie de cet office. Clin à ceux-là qui nous suivent malheureusement de loin. Ils ont donc euh, envie d'être là, mais malheureusement, de loin, on vous dit ciao ciao. Clin à vous tous. Merci beaucoup. C'est vrai qu'ils suivent GMS de loin, mais Mohamed, je de recevoir. C'est la radio la plus proche. Oui. Je de recevoir un message de, de la France, un étudiant. Il s'agit bien de. Abdoulaye Gueye, il est étudiant en France. Il nous suit justement à l'instant même. Plein d'œil à vous. Merci, frère, pour le choix apporté sur le groupe Nous sommes Sud. suñu yi Paris. Eh, waa Paris. Mhm. Abdoulaye Gueye. ah waaw loolu nak mom wax deug yalla ñun war nañ ci aussi le basket aussi am nañu beaucoup de nos jeunes qui sont actuellement en France. D'autres sont devenus des techniciens comme euh, quelqu'un comme Jean-Charles Boudiabi Prince. Il est coach euh, d'une équipe régionale Fofo. Bodjele aussi, Adam, Adam aussi. Il a aussi euh, la petite catégorie en, équipe de France. donc nous nous encouragé nous nous anciens aussi on a beaucoup d'anciens joueurs hein, qui ont peut-être raccroché Nous aussi nous ngi au passage. très bien coach mm. nous justement comité d'organisation parce que ça n'a pas été facile hein. mm. et depuis lors ils se sont débrouillés en tout cas. Mm. pour euh, faire vivre on suivait de loin certainement. Euh, ce qui se passe ici mm. par le biais du président de la Ligue, à, qui nous allons tirer un grand chapeau, le président Ibrahim Sol Sidibé. En tout cas, il a beaucoup fait pour ce sport euh, euh, Il depuis qu'il a donc accédé à la ah, tête. Il est donc sur le podium, je le vois de loin. Hamna peut-être occasion essayer d'arracher quelques mots sur mm. mon président ak ñu j'étais là pour nous j'étais là j'ai suivi mm. votre bi euh, je parle en termes de commentateurs commentateur et d'observateurs justement présentement jour boobu noonu bu président ñu est ce qu'il va y arriver mm-hmm. mais je pense que peut être mu même si c'est n'est pas le moment de faire le bilan mm-hmm. mais quand même c'est le moment de l'encourager ay jéego yu qu'il faut saluer oui non mais dans tout travail ça il est bon par moment de faire un bilan à mi court à mi-parcours mm-hmm. et boo en deux ans ce qu'ils sont parvenus à faire ici aucune ligue n'est encore parvenue à faire ça. Nous les encourageons en tout cas à aller de loin. Mm. Notre caméraman Famara Goudjabi, qui n'est plus là, de loin je l'aperçois. Il est dans d'autres histoires. Maintenant, Famara ci PC <laughs> mais aussi euh, voilà justement je voulais vous en parler justement Abou Seck. il est. Que je euh, salue euh, de passage, oui. Mais non seulement c'est un doyen, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup accompagnés, mais aussi il est vice-président de la fédération. C'est le cinquième vice-président de la fédération. De de football. Voilà, justement. Les Aïssatou Seydi et consorts. Donc, vice-président. c'est le représentant du président de la fédération ici. Voilà, Légalement, il représente le président de la fédération qui sera là certainement dans les jours à venir, Mohamed Sagna. Nous allons, nous allons y revenir largement. aujourd'hui ñu gis ni euh, en suuf. Mm-hmm. Euh, waaw ma nga wëyal. Ah, allez-y waaw man li ma bëggoon wax rek. waaw euh, mooy moo di tey yeneen année neewoon nañ basket dee na fii parce que bu ku fàttali histoire basketball Sénégal mm-hmm. euh, rawatina Ziguinchor mm-hmm. di nga xamni ay naan ay naanaan ak ay ponkal ñoo nekkoon ci wàllum basket bi ñu def fi ay jéego yu bare bare bare mais à moment lépp stagné mu am benn léthargie euh, ci domaine bi ni mel est-ce que tey mën nañu wax ni lu ñu doon dund ci basketball ci ay jamono yi nga xamante ne xëy na ñun sax juddoowuñu woon mais dégg nañ ko mhm. gis nañ ko à travers mën mhm. nañ jàpp ni mhm. euh, naw yi nga xamante ne nag tey ñoo ŋànk basket bi ñu ci yëngu di ci fubal ak ñi ko yor di ko doxal est-ce que mën nañoo jàpp ni Je ne sais yegg fu ñu va dina trop parce que damay dégg chaque fois nit ñi ils font un mauvais jugement pour le basket de la région. parce que quand on me dit que niki le basket a régressé man dama xamul ñom naka lañ koy jauger naka lañ koy parce que si on veut comparer notre basket nga toog fi rek amulo ben paramètre amul amo beneen opposition bu nekk ci kanamam pour nga mun ko comparer. Devenant tu fais un jugement subjectif alors que les jugements doivent être objectifs euh, parce que man suis évalué, je mes évaluer euh, nos compétitions que les équipes qui nous ont représentés nous ñu au niveau national mais beaucoup. Mais au niveau national nous nous euh, il y a deux ans de ça, c'est l'année à laquelle SMT de Giguinchor m'a mouillé. CMT Bobou, équipe Giguinchor Basket l'a gagné en demi-finale. Hein? Donc sur trois équipes féminines, Giguinchor Yoboul, les deux équipes, nous avons quatre, nous carré d'Asbi. Vous aussi les équipes masculines. Nous avons deux équipes, l'Université Assansec Et euh, l'équipe de Kolda l'équipe de Kolda aussi a été battue en demi-finale. kon mënuloo lo ni ki basketu Ziguinchor d'avoir des gannaaw. des gannaaw par rapport à kan. L'équipe yi fay équipe Dakar ils ont toujours été au-dessus. Euh, euh, des autres régions. parce que nous aussi, len may chance moi, que Niki, ils ont des sparring partenaires des équipes de première division. Ils ont un championnat qui est long, euh, benn bi fii ñun suñu malchance mooy que ni kii nous faisons un championnat soo paree championnat bi di nga toog trois ou 4 mois doo am sparring partenaire nit ñi dem nañu vacances taw bi aussi euh, dal si jusqu'au mois de novembre, Ngadora Dem pour les phases finales de monter en première division. Pendant ce temps, les équipes de Dakar, nous avons par semaine, mais c'était correct, nous commençons la compétition. Donc, si nous avons que basket au Gigan Shore de Fadel Luganao, man lolo luma diakhal, luma Nous sommes les champions de cette première édition de la Coupe du Maire. qui sont là, qui sont là, qui nous avons am ben trophée avec une enveloppe de 200 000 francs les vaincus ont un trophée avec aussi ben enveloppe de 100 000 francs ça montre que la coupe est restée à Ziguinchor mm. et c'est la jeunesse de Ziguinchor qui gagne c'est le basket régional qui gagne vraiment nous remercions remercier monsieur le maire qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce euh, euh, de cette finale-là. Mais aussi, il faut dire, accepter de dire que Niki aussi, c'est pas sa première participation. Hein. parce que euh, si j'ai bonne mémoire, il, en début de saison, le maire nous avait reçu et avait subventionné et la Ligue et les équipes qui étaient Giguinchor, CMT, Larry et l'université euh, de Giguinchor ku si nekk jox na la 500000. équipe CMT bi nga xamni ne moom moo première division joxon nako déjà 1 million. Ensuite, il a donné 1 million 500 000 à la Ligue. Lolo mom, c'est des gestes euh, à saluer, à saluer. mu nek lu am solo li dé tax ndeysaan xalé yi gëna a euh, bëgg li nga xamante moy mooy ce sport euh, mu nek sport bi nga xamante ne tabaraka macha amal na ay djégo yu am solo amal na ay résultats yu positif fi ci euh, Sénégal li jëm ci compétition euh, masculine comme féminine ñu gis ni équipe nationale bu Sénégal jot na am ay raaya yu bëri ci wàllum basket te loolu nag gisaguñ ko ci wàllum football ba tax na sport bi nag war nañ ko gën a jàpp mu dëgër fulal ko ngir ñu mën a euh, pousse tout temps yi nga xamantene ne ñoo nekk ci ligue euh, régionale yi. Mm. ñu mën a euh, percer ngir ñu Mais jël mais football bi pourtant nak dina ñëw de dañoo rek mais man pense koy gis dans un futur très très très très proche parce que quoi qu'on dise puisque la ñu ngi ko bok ci compétition internationale yi en petite catégorie. lolu mo ñuy nous tax ñu dem jàngi. ñàkkoon nak di dem ci compétition petite catégorie da dem ben nek enseignant rek aussitôt nga dem attaquer les compétitions internationales mhm. mhm. lolu yombulone mais au fur et à mesure ñuy participer ci compétition yi mhm. dem jangi ben at ñaari at ñetti at da ngay acquérir ben expérience bu extraordinaire wa CMT basket club ñu ngi nonu ci kaw euh, il faut toujours immortaliser des moments exceptionnels l'histoire retiendra des moments inoubliables l'histoire retiendra félicitations les filles coach Eh, bi ay ak ñoom seen ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax ci liggéey bu ñu def di encourager équipe bu perdre. ci waxtu boobe am na ku dugal pañe. daa mel ni Larry Diouf moo dugal pañe. waaw waaw mbir dooraat na. 29 déedéet Azuc a dugal. Azuc a dugal Azuc a dugal. voilà Azuc a dugal pañe. donc Azuc Azuc 33. oui Larry Diouf 29. 4 ah, points dooraat na. pression maa ngi jóg. 4 points d'écart ci waawaaw waaw ndeysaan dëggal ma lii ay xeetu kii la ay xeetu baax baax la ay xeetu baax la suñu cosaan la <laughs> ñuy fàttali lu bëri ndeysaan ca Kër Massar di nuyu gars yi nekk ci Kër Massar fàttewu ñu leen <laughs> Mohamed Sane yaa ngi fàttali de ba daanoon toj sabar yi rek lu am solo <laughs> Ah, euh, tout cas. Waouh. waaw. mooy mooy li ma la rek. Euh, Ndari Diouf xaw am difficulté pour attaquer cette défense de zone 2-3 là. Uh-huh. Euh, ñu ngi en tête, la mais aussi il faut que ñu tu fais la passe ensuite tu gagnes un peu de terrain. mais bëgg a passante gis nga là ils viennent de perdre le ballon pour 24 secondes d'attaque. attaque. Mm-hmm. xam nga basket nag aussi moi, dañ lay booy saa yoo yoree bal rek. dafa am temps bi nga xam ne ki da nga koy attaqué soo tiireewul rek mooy da ngay perte bal bi c'est 24 secondes. ah, ah waaw waaw bi dugg na waaw pañe ah, la pañe la pañe la pañe la pañe la. ñoo ngi doxal wa wa ASUP nak ñoo ngi commencé creuser écart bi. waaw parce que gis nga ba léegi Ndari Diouf difficulté bi la am pour euh, attaquer cette défense 2-3 là. donc là c'est un carton décisif. wa très décisif très très très très décisif. wa ASUP ñu ngi noonu di doxal. Attention C'est toutefois Azuk marque ce panier à Bonne défense pour euh, Bonne défense de la ah, Région. Bataille Azuk ñu ngi noonu bàyyi Et dans la boîte non malheureusement. Malheureusement. Ouais, il fallait que tirions. parce que 24 secondes il une guerre voilà c'est un tir précipité. Voilà, malheureusement. Donc euh, Yoyo tu perds déjà presque 50% de tes capacités là. waa ale Gaza fu mu toll nii tëgg nañu wa sonn ñoo ngi ne ràcc toog xam naa di xaar. dernier morceau ba may leen ñu waa ale Gaza waa <laughs> ngi leen di siyaar c'est pas facile c'est pas facile yombul de. Ndari Diouf nag euh, coach bi waroon na mun jël temps mort dès à mu jéem euh, defaraat xale yi benn yoon. Ah parce que euh, sinon rek ça risque d'être être tard. Mm-hmm. waaw parce que gis nga Hassan euh, Seck su dugalee panier bi. après il sera un peu difficile pour Larry Diouf mu mu mu jëli 7 points yi. si si carton bi. ñoo tenté 3 points mais doxul. doxul de waaw. ils sont en train de tout tenter. Mais ça ne passe pas. Oh, fois si c'est passé. C'est exceptionnel ça. Il a tout tenté. Wow. Il a reçu. Larry Diouf ne défend plus parce que nous avons on tire à 3. ils ont tiré à 3 points. Dieu le rebond, Gagné pour tiré à 3 points. Le défenseur sur le porteur du ballon, il était statique. Ah ouais. Il était. Ah ouais, ah ouais. Il a, tout tenté, il a reçu ce panier de 3 points. Ah oui, oui, oui. Et là, le score. Mm. Et de 29, 38. 29, 38. 9 points d'écart. 9 points d'écart, ah, c'est ah, jouable. Ah, non, c'est plus que jouable. Hein, 3 euh, points. que, 3 points. voilà, justement. 3 ouais. à 3 points. Ça peut se marquer en une ou deux minutes, coach. Oui, mais euh, c'est juste 3 attaques. Hein. C'est juste 3 attaques. Hein. Donc, 3 euh, attaques, si tu parviens à faire 3 tirs primés donc euh, facilement tu mais aussi nous dañu forcer pour tirer coup trois points des points da grignoter par moment et surtout quand on n'a pas la main tu vois ñom gis que li may wax ba légui rek parce que mënuma comprendre une équipe jouer une seule défense depuis le début de la rencontre mais plus match bi mais vous ne parvenez pas à résoudre cette oh. équation là vous voyez il confond de vitesse et précipitation. Et puis ce n'est pas le moment parce que. Il faut se concentrer. Il faut se concentrer. Voilà, nous sommes à un carton décisif. Très très décisif. Voilà, waa Asik mu Nous sommes borom Le numéro 6 percé na ko de de 3 points non Nous na ci Tibir. Amnako man comprendre moi légui pourquoi le coach ne prend pas de temps mort. waaw me calme. calmer ah, boy gis nga. dañu bëgg bëgg dem sur des exploits individuels. 49. attention 42. oh oh. pression Mangi ngi C'est non le moment de war le ah temps mort. C'est temps mort. une obligation C'est une obligation. turbine nga ay rek parce que c'était un carton bi ba léegi euh, Larry Diouf panier faute am nañu faute am nañu faute am nañu faute mais carton ils ont joué 4 minutes sans panier et 7 secondes sans marquer de point et pendant ce temps Azuk, nous ñu ah, assuré ah, je pense que Ben panier eu 3 points ak a eu 2 points voilà le leen ce qu'il a fallu nous commencer creuser et Ouais, parce que en ah. moins de en moins de cinq minutes. Ouais. Euh, est parvenu à mettre 12 points. Descendre. 12 points. Alors que Larry Diouf n'en a pas encore marqué au troisième partant. Et je pense qu'il est temps que Larry Diouf euh, se réveille. Se réveille. Ah, il faut mouiller ou de. waaw ah, dafa war a yeewu war a yeewu. ndaxte bu yeewuwul. may ragal ah non dëgër na dëgër na dëgër ils assurent ils, ils viennent de mettre leur premier point 30 42 12 points d'écart nous jouons la cinquième minute ou bien la quatrième minute de ce troisième carton. De ce troisième carton. L'avant-dernier. Wow. Voilà. Nous jouons la cinquième minute. Voilà. Nous la jouons cinquième la cinquième minute. C'est ça. Attention, Azuk ñàkk nañu pañe boobu. wala Diouf ñoo ngi noonu di dem. waaw gis nga xoolal attention gis nga li ñuy bëgg a dem ñàkk na bal bi. parce que waaw waaw dina ko ñàkk. parce que yow kese nga. nga bëgg fa fekk 3 4 joueurs. ah ñàkkaat na ah, bal bi attention manqué. <laughs> Quelle perte de balle Bien joué. Bien joué. Bien joué. 32-42. 10 points d'écart. Alors qu'il reste 15 minutes. non, 15 minutes. Ah, non, non, 5 minutes. Ah, waouh, ça va. Waouh, waouh, waouh. 15 minutes, coach. 15 minutes. Azuk Nakosi, aussi Momo momo parce que ne mené pas 12 points d'écart ba noppi des bazar des attaques n'importe comment. Ah donc toutes les attaques nous dañ ko jouer au-dessus des des des des 20 secondes. il faut beaucoup de concentration. il y a un joueur de zuc qui se tord de douleur. il a reçu un coup de genou. pharmacie il a reçu un coup de genou. Dans si luwaay. un na secours soxla na assistance. Ah yi ah équipe de pas na am. Eh, xam nga au basket. bi bi. 4, ah, ah? bi. bi waaw waaw waaw waaw. bi solo. jox lañ ça encourage. ça encourage. merci beaucoup. sol ay coach Mobile. <laughs> Euh, donc c'est le moment justement Larry Diouf entraîneur bi war woo profiter de ce temps d'arrêt-là, de me remettre les choses en place le plus rapidement possible. Parce que si nous perdons carton béni, dina metti pour nous jëli le quatrième carton parce que c'était c'était aussi l'équipe universitaire a des joueurs beaucoup plus expérimentés uh-huh. voilà euh, Bon j'ai équipe de la peut-être euh, un seul joueur moi j'ai fait am expérience muy Aye Ndiaye donc moi qui a eu à jouer pendant longtemps mais le reste ñoom amuñu won chance euh, en fait euh, ñu ngi door a génn école de basket ñu ngi door génn école de basket bien vrai que participer nañu ci ay compétition. mais ce ne sont que des compétitions départementales hein. fajkat ba ngoog faj na waji ba pare xam naa waaj day gëna sawar nak waay day gëna sawar. way ambiance lii mooy ambiance Mohamed. waa léegi ñu ngi jéem a suivre le douze au lancer franc. yi ay étudiant lañu. lii dafa baax lii day dundal xol. xoolal ma lii ci dëgg-dëgg. waaw Mohamed voilà là on est On est à 9 points. on est à points. Il réussit le premier. Espérons qu'il va réussir son deuxième lancer front. Faire un 100% au lancer franc. Ah oui, du 100% au lancer front. Ce qui réduit le score à 8 points d'écart. 34-42. La pression est haute. Ouais, ouais. Du Kisni. Voilà, marquage

waa ji mu ngi noonu insister. waaw deux points. là maintenant on est à 6 points d'écart. waaw ah ñu ngi 38. léegi euh, université ñom ñoo xaw jaxlé touti. 36 42 ñoom ñoo xaw a jaaxle zone de turbulence bi mu ngi changer de camp. waaw waaw waaw parce que viennent de prendre un 6-0 là. waay. heureusement heureusement waaw. tam yokk nañu Ben. waay muy deux points. deux points de attention y' a cinq joueurs gis nga Lari Diouf nag manque d'expérience expérience bi lii la yow da ngay nekk dans la zone avant tu es seul nga bëgg attaquer attaqué cinq personnes. day metti day metti day metti day metti il faut coach bi xoolaat mbir yi. il faut ñu xoolaat waxaat ak gonay surtout nak surtout. waay ah bi rafet na. Ah, waaw waaw bii rafet na. moom laa lay wax tant que ñu ngi attaquer intervalle rek mom moy faiblesse su défense de zone. c'est ça waaw être à droite attaquer les intervalles avec euh, les lignes de fond. Dans le moment, mooy les faiblesses des défenses de zone. Descends. 5 secondes ballon 5 secondes. Amélie. Tamor le 3 euh, minutes 6 secondes. non temps mort temps mort. 5 secondes de possession. ah 5 secondes de possession yi. xam un joueur bi aussi bu le ballon bi pendant 5 secondes mënul dribbler mënul passe mënul def dara. waaw bu aussi il perd le ballon. ndeysaan waaw. non. ati. Amna solo. Amna solo.

de manière collective. loolu nag moo tax ñuy naan ndeysaan collectif am na solo. torop torop hmm. loolu mooy équipe. looloy équipe ñoom góor gi signé dañuy jouer en collectif. ah way way way ñoom Jojo dañuy jouer en collectif. waay ñoom Aya ah. eh, eh, eh, ay ndaanaanam ngoog. ñoom ñoom Yacine Diop. ndeysaan duñ leen faté ñooñu. ndeysaan. nga ni ñoom itam def nañ lu bari ci basketball. panier c'est fait premier panier réussi. premier lancer franc réussi. s'il parvient à faire du 100 au au lancer franc. ne réduire score bi. à 6 points d'écart effectivement. deuxième. il le réussit il le réussit. 40 46. voilà oh maye na ko. i il faut mettre. oh bien joué. waay waay waay 44 46. ah. ma investé day dem temps mort. day dem temps mort. seere. non investé il faut mu jël temps mort aussi. Eh, parce que naroon na ko jël. bu yàgg bu yàgg bu yàgg <laughs> na ko jël bu yàgg. dafa mel ni yaa ngi ciy bëgg a. <laughs> <laughs> mais suis affaire coach. Depuis Le premier match je suis léegi. Mais système c'est que l'idée c'est toujours au niveau des organisations offensives comme défensives hein, de part et d'autre la c'est juste euh, quelques réglages à faire. Un temps mort qui permet aux deux entraîneurs de parler aux joueurs. Pour essayer donc de corriger les imperfections pour éviter d'encaisser le maximum de paniers parce que nous jouons un carton décisif. Très, très, très décisif. Très, très, très décisif. Le troisième carton, c'est le carton le plus décisif pour un match de basketball ball jaa ngi Wa Azuk waa Azuk ñu di deux minutes moo des ci numéro 11 il est bon il perce attention ah c'est compliqué compliqué. Le dossier numéro 5 de la suite, Il va réussir. Non C'est compliqué. La Diouf qui repart. Ndari Diouf il dafa war calme. xoolal dead, dead, dead, dead. oui C'est des balles perdues on xamante ne ngi a bëri ah. mais dafa bëri dafa bëri. yow déjà yaa ngi commence à douter. Uh-huh. défendre nga le ballon donc da nga war a ce sont toujours ces mêmes erreurs là qu'ils commettent. erreur de jeunesse erreur de jeunesse une bonne défense sur le gars là ah waouh Dans leen ñu image Issa. le nouveau caméraman Issa Sadio ñu ngi koy siyaar. Université Assane Seck bu Ziguinchor ñu ngi non di doxal ñak nañ bal bi ñàkk nañ ko contre-attaque fofu rap waji dee dem pañe non non manqué na ko manqué na pañe bi oh oh manqué na ko 42. 42. 46. 46. À 1 minute 30 secondes de la fin. De la fin de ce troisième carton. Hassan sec aussi, ils ont un peu déjoué. Ouais, ils ont déjoué. Parce que, à un moment donné, ils ont déjoué. Non, ils ont, ils ont beaucoup déjoué. Ben Niki ils confondent vitesse et précipitation. Tout à fait. Parce que déjà, c'était venu jouer déjà dès la troisième minute. L'équipe adverse, ils ont déjà 5 fautes d'équipe. Donc, ont toutes les fautes que nous avons, donc c'était pour, pour, pour lancer Malheureusement, euh, non plutôt l'équipe de Larry mais malheureusement ñoom dañuy yàkkamti dañuy yàkkamti alors que Nikis nous nañu dem ndànk-ndànk du mu dee provoquer la faute ce qui leur parle voilà déjà ils ont ils commencent à avoir un bon réussite euh, euh, une bonne réussite plutôt au tir euh, au lancer franc parce que jusque là là ils viennent de faire du 50 ah, 50 50% de réussite, il a manqué l'autre lance franc. Pendant ce temps, cette équipe de la SUC euh, mène à l'attaque du Minonou. Attention, la défense qui s'interpose jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à retrouver la faille pour inscrire les deux points. 9 secondes à attaquer. 9 secondes, attention, ils sont obligés de chuter. Faute. Il bénéficie de la faute. ouais, il bénéficie de la faute et de deux lancers francs. Et de deux lancers francs.

il a une belle adresse au niveau des 4-5 mètres. Mais je ne sais pas pourquoi on ne lui donne pas le ballon suffisamment. On ne lui donne pas assez de ballon. 50% de réussite. Moi, je donne 100%. Sénégal mom dañu deung loxo Voilà, Madame. franc Parce que dañ ko répéter aux entraînements aussi. C'est ça. Vous répétez répéter 52 secondes. 49 secondes pour la fin de ce premier carton. Nous venons du La La Diouf manqué nañu panier bi. Attention, attention, attention. Quelle défense Quelle défense Quelle défense Oui. Wadi contre Nabalbi. La défense est bien là. Il est La défense est en train de veiller au gré. C'est ça le, de la défense. physique. 36 secondes, 35, 34. Ouais. Ah ouais. 33 secondes pour ñu jeexal carton bi ni mel. ñu soog mu ñetteelu carton bi waaw. ñetteelu carton bi. waaw jeexee ñu dem ci quatrième carton bi. foofu nag la mbiri di euh, voilà di lépp fa lay yem. en tout leen di jaajëfal. wala mu doon neex sax euh, Dari Diouf dugal euh, ñaari lancer franc yi. Uh-huh. bu boobaa dañuy dem avec deux points d'écart waaw. waaw mais loolu moom j'ose j'ose imaginer que quatrième carton du yomb de. non du yomb du yomb du yomb. loolu bu du yomb ce sera pas facile. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. faire au lancer fond oh lay rate le premier lancer man waaw man les gars c'est des moments où. c'est des moments où avec score il faut mu toll les lancers francs on doit les assurer. tout à fait attention ñàkk ah, na ah ouais, ouais. 30 secondes 28 27 25 il va perdre heureusement hein. récupération attention oh oh. na ko yow may nga na à 13 secondes menako. na panier raté Amna na faute l'arbitre à 10 secondes de la fin de ce troisième quart. 10 secondes. ce n'est plus loin. Qu'est-ce que manque d'expérience de nos joueurs hein? D'abord, il y a un écart de 4 points. nga a am possession de 33 secondes mais tourner le bi mais yàkkamti perte bal bi mais il bal bi de la balbi, nga def faute de voilà il réussit son premier lancer

c'est juste le temps d'une possession. Ouais. Oh, il, il, perd le ballon à 5 secondes de la fin. L'autre aussi le repère. Mais ça, bon, ouais. C'est la fin. Voilà. Extraordinaire. Extraordinaire. Vous restez le gardien de la confirmation. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes en, 33 secondes. Wow. Équipe Boussinek attaque 3 fois. Mm. Calculez le 33. Donc cela veut dire que Niki c'est en, euh,

lancé franc yi raté nga jëlaat encore yow dem en possession tu perds le ballon doy bi dernière pàcc bi dernière mbir mi nga xam ne foofu la ñu tàggatoo justement ak euh, ñaari équipe yi ñuy xool si ñaari kan mooy raw gàddu gi bu ko defee mu mën a remporter finale bi c'est entre Asuka université à Seck bu Ziguinchor ak Diouf championnat bi coach mhm. ngi doon wax euh, championnat bi euh, Larry 62 à 58. waaw donc ñu match bi. Mhm. match la bi nga euh, Diouf mhm. mais gis nañ c'est tellement serré donc euh, ñu ngi dem ci dernière partie bi. Hmm. partie boobu xamante ne moo leen di waaw xam nga nag euh, les matchs s'assemblent mais ne se ressemblent jamais. absolument les matchs s'assemblent mais ne se ressemblent jamais. bon la lors de leur dernier match man dama ne commissaire euh, benn match à Bignona moo tax seetaanu ko donc le résultat est réglé à ce mais j'ai eu je, leur avais dit que Niki, il faudrait que vous fassiez attention à la radio parce que c'est une équipe qui ça fait maintenant trois ans nous ngi Nous et que à tout moment ils peuvent renverser la situation hein. c'est le carton de la confirmation de la confirmation Et puis deux, points d'écart, c'est mille fois rien. Hein. Et puis en plus, c'est la qui a la possession de la balle. S'il le réussit, Attention, exceptionnel. Trois points euh, reçus. Voilà. Non, non, il a, il, euh, non, non. Il a mordu la ligne. Non, non, le ballon n'est même pas rentré. Il n'est pas rentré. Ah, ok. Ok. Je pensais que c'était trois points. Voilà, qui est avec le milieu. Heureusement. Heureusement. Panier. Voilà. Parce que Tay, Rek, Tay, Tay. Ouais. Deux points, quatre points, c'est rien. Tay, Rek, concentré. Wow. Qu'est-ce yéen a mais ce c'est que aussi utilisons ce utiliser jeu intérieur. Mhm. voilà là il vient de donner le ballon au joueur intérieur Nous bénéficions d'une faute. Nous bénéficions d'une faute. comme je vous le disais tout à l'heure mhm. au bout de quatre fautes à la cinquième faute déjà toutes les fautes sont attirées. voilà toutes les fautes sont euh, attirées. Euh, après euh, kaay nous allons euh, arracher quelques voilà la ligue régionale de basketball coach ñëwaat solo voilà. le temps que nous avons intervention coach. Nous le temps que nous am coach. président. Sacré Sol on a assisté à votre élection ici au stade. On est aujourd'hui euh, témoin des faits. Effectivement. Président Sol Sylvé, des pas ont été consacrés pour ce basketball. Vraiment. On vous conseille cela parce que nous sommes des observateurs. Nous avons suivi cela. Ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Merci. Mais vous avez fait beaucoup de choses. Nous vous encourageons. Merci beaucoup, merci. Vous n'êtes pas encore arrivé. L'heure du global de votre mandat. Mais nous vous dirons merci et du courage. Merci. Continuez sur cette lancée, vous allez y arriver. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre la grande finale. Vos impressions après avoir parcouru des, matchs jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est en train de suivre la finale ici au stade de Diatra entre Asik et Larry Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, mon ami. Vous avez parfaitement raison. Hein. Aujourd'hui, c'est la consécration, la consécration, A consecrar com esses demônios.